Ces hommes-là ont été cités sous pression de tortille. J'allais même mourir. J'étais suspendu. Il fallait citer les noms pour me pour, sauver ma vie. Mais ceci-là, je, n'ai pas cité de noms à ma conscience. C'est ce que je suis en train de vous dire. S'il vous plaît, ne, nous écartons pas du débat. Est-ce que vous êtes le seul neveu du président d'Addis ah Ousmane Sonko yaakaaru Ndawi, Ousmane Sonko yaakaaru Sénégal kon Ousmane Sonko yaakaaru Africa, Ousmane Sonko ci kaw sa kanam ci Ousmane Sonko président. Ah, c'est au président d'Addis de demander ça. Mais à vous aussi, puisque vous êtes de la famille. À vous aussi. Alors, vous êtes le seul neveu dans, la vie, on ne peut pas avoir un seul neveu. Ah si Peut-être que certains ont un seul neveu. Vous, est-ce que dans votre famille, il y a d'autres neveux du président Dadis en vie aujourd'hui Toute ma famille elles sont des neveux de Dadis. Ok. Donc, alors pourquoi c'est vous seulement qui, qui êtes à la barre ici Moi, je suis militaire. Je travaille auprès de lui. Les autres qui ne sont pas militaires ou qui sont militaires, personne de la famille, de l'entourage du président Dadis n'a travaillé avec lui pendant toute la gente, euh, pendant tout son ministère, pardon. Vous êtes le seul Ici, à la base, je n'ai pas vu un neveu de Dadis. Mais il y a de ses neveux ou frères ou sœurs ou en tout cas des parents proches du président qui travaillaient et qui collaboraient avec lui pendant qu'il était président, oui ou non Tout le monde travaille avec lui non, moi je ne parle pas de tout le monde. Je parle spécifiquement de votre famille. Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres personnes qui ont collaboré avec le président Dadis ma, famille, ma famille biologique, je suis la seule personne. Maintenant, et, la famille élargie Puisqu'il n'y a pas que votre sœur qui soit liée au président Dadis et votre mère, pardon, qui soit liée au président Dadis n'est-ce pas Vous avez des cousins Reprenez, s'il vous plaît. Je dis, dans votre famille, la famille présidentielle de l'époque, est-ce que n'y a pas, vous n'avez pas des cousins ou des frères qui travaillent et qui collaborent avec le président d'Addis Oui ou non Je ne sais pas. Vous ne savez pas Oui. Très bien. Vous le saurez peut-être un jour. Ensuite, vous avez dit que si nous considérons que vous êtes là, puisque vous dites que c'est un règlement de compte, alors pourquoi, quand, quand il questions questions? de faire des avancements au niveau des militaires. On n'a pas supprimé votre nom. Pourquoi Quelle sorte d'avancement Est-ce que vous êtes passé de lieutenant à capitaine Merci, monsieur le Président. Est-ce que vous êtes passé du grade de lieutenant à capitaine par un décret du président Konaté Oui ou non Le général Sekba Konaté a fait un décret pour tous les militaires. Non, moi je parle de vous. Est-ce que vous avez bénéficié d'un décret d'avancement Tous les militaires ont passé, tous les militaires. Donc comme je suis Est-ce que vous pouvez vous contenter de répondre à la question Est-ce que vous, Marcel Guilavogui, vous avez bénéficié d'un décret du président Konaté Oui ou non Affirmatif. Alors, est-ce que c'est si difficile Alors pourquoi il vous aurait avancé en grade s'il y avait un règlement de compte dans votre affaire Non, je ne sais pas c'est une bonne question. Le tribunal l'appréciera. Maintenant, on va venir euh, au niveau des faits. Parlant de... Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu qu'est-ce qui vous est arrivé le 21 septembre 2020, 2010, 2009, pardon Audit Le 21 septembre, est-ce que vous n'avez pas eu un accident je ne me souviens pas de ce, ce que mais je me souviens, j'ai fait un accident et je suis parti à m'a à la clinique amouroise. Mais je ne me souviens pas de la date. Mais vous vous souvenez quand même, vous êtes rendu à la clinique Ambroise pour des soins Je suis parti à la clinique Ambroise pour des soins, mais je ne me souviens plus de la date. Vous êtes resté combien de temps à la clinique ah, Je dis ici peut-être 4 heures comme ça, parce que j'en fait la radio, ainsi de suite, convoqué un médecin qui voulait suturer ma langue. Donc on a un peu duré. Très bien. Est-ce qu'à votre avis, 4 heures peuvent suffire pour une opération pour recoudre une langue 4 heures. De votre arrivée à votre sortie, il ne s'est écoulé que 4 heures de temps. Pour une opération aussi lourde que de recoudre une langue, est-ce que c'est possible scientifiquement et médicalement ah, je ne suis pas médecin. Merci, je le sais. C'est impossible. Donc, vous n'étiez pas à la clinique parce que vous avez perdu, que vous, avez, vous aviez la langue coupée. Vous étiez là-bas pour autre chose. Je n'ai jamais été à la clinique Amourage pour d'autres choses que très bien, mon accident. Ensuite, vous avez dit que ces documents-là auraient dû être versés au dossier, mais que c'est votre avocat qui les a égarés. Est-ce que vous maintenez cette déclaration je n'ai pas dit que mon, avocat l'a égaré. Vous avez dit quoi L'avocat m'a dit, j'étais en prison déjà, qu'il a déposé ses documents au niveau des juges de pôle. Il vous a dit avoir déposé les documents Oui, parce qu'il demandait, il cherchait toujours que je gagne une liberté provisoire. Il n'a pas été obtenu. Mais nous, on n'a pas vu ces documents dans le dossier. Comment cela s'explique Je m'en remets à Dieu, je ne sais pas. Non, on ne s'en remet pas à Dieu ici. Il y a des faits qui sont articulés contre vous. C'est simple. Dieu est pour tous. Nous ne sommes pas ici pour Dieu. Autrement, on serait dans une église ou dans une mosquée. Ici, c'est un tribunal. Arrêtez de faire des références bibliques ou religieuses ici. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Est-ce que... Comment s'appelle votre avocat votre, L'avocat qui, que vous aviez pris au départ, comment il s'appelait Comment il s'appelle, pardon À l'époque, c'est Maître ici là. Est-ce que vos conseils actuels ont pris contact avec lui je ne sais pas. D'accord. Ça aurait dû être fait. Donc ces documents-là ne figurent pas dans le dossier. Je vous apprends cela. Deuxièmement, Monsieur le Président, Monsieur Marcel a déclaré que quand il a quitté la clinique, il a dit à sa femme, il faut garder ces documents. Ils vont servir à quelque chose. Pourquoi vous avez dit ça Moi, j'ai pas dit à ma femme que cela va servir à quelque chose. Il y a la vidéo du vendredi passé, et pardon, du, mercredi passé. Oui, vous pouvez, relire, mais moi, j'ai pas dit ça. Ah bon ah, Vous l'avez déclaré ici Non. Est-ce que ce n'est pas en prélude à éventuellement vous justifier pour le 28 septembre Ce n'était pas dans, dans cette optique que vous aviez fabriqué ces documents, même s'ils ne sont pas versés au dossier. Non. Très bien. On va venir à votre statut. Vous avez dit que vous étiez un officier, vous travaillez dans les chars. Si l'expression ne vous convient pas, je m'en excuse. Vous êtes un charman, voilà. On m'a filé l'expression. N'est-ce pas Affirmatif. À quel moment vous avez été recruté euh, à la présidence Dès le début. Dès le début, c'est-à-dire La prise du pouvoir. Ah, en 2008 La prise du pouvoir du CNRD. Du CNRD Du CNDD peut-être La prise du pouvoir par l'armée conduite par le président Moussa Dadis Kamara. Très bien, très bien, c'est bien dit. Vous étiez combien dans votre unité au niveau de la garde présidentielle Il faut qu'on demande l'effectif. Vous de l'effectif. Il ne pas chargé de l'effectif. Donc vous, vous étiez au, plus près du président Dadis, n'est-ce pas Je suis de la maison. Non, moi je ne dis pas que vous n'êtes pas de la maison. Je dis si vous êtes de plus près, est-ce que vous étiez au niveau du salon ou dans l'antichambre Votre rôle c'était où Vous étiez où exactement quand vous étiez de, service, vous étiez où Vous vous postiez où Nous sommes là pour la sécurité du président. Partout où il est. Prenons le cas, par exemple, il est à la maison. Où vous vous situez exactement Est-ce que vous êtes à la rentrée de sa chambre ou au salon il n'y a pas de point fixe pour une garde. Très bien. Donc, ce qui signifie, quand il est en, quand il est en réunion avec des personnalités, forcément vous êtes au courant, puisque vous êtes toujours ensemble, n'est-ce pas Ce n'est pas forcément. Ah bon Pourquoi C'est selon qu'il a besoin d'assister à sa réunion, et qu'il les invitera. Non, moi je ne dis pas que vous assistez à la réunion. Quand les personnalités viennent le rencontrer, vous pouvez au moins être, vous êtes au courant que tel ou tel est venu voir le président d'Addis puisque vous êtes de garde, n'est-ce pas Vous êtes à ses côtés, oui ou non Ce n'est pas à tout moment qu'on peut rester auprès du président. Ah bon Bien sûr. Vous avez dit que partout où il est, vous êtes là-bas. C'est parce que vous, avez venez, vous venez de déclarer tout de suite Oui, mais ce n'est pas à chaque moment. Comment Ce n'est pas à chaque moment. Je n'insiste pas. Alors, votre unité, comment étiez-vous armé Quels sont les armes, quels sont les types d'armes que vous avez au sein de la garde présidentielle Quels sont les types d'armes que vous avez Que moi j'ai, je vous ai dit que j'avais un PMAK et un code 45. Vous aviez un PMK et un code 45. Est-ce que Certains de vos éléments n'avaient pas de grenades défensives. Je ne sais pas. Ah si Vous étiez très près du président, vous étiez l'adjoint de, de donc vous savez quand même que parmi le groupe, il y avait des gens qui avaient des grenades. Oui ou non Vous n'avez jamais aperçu une grenade avec euh, un garde présidentiel On ne peut pas envoyer une grenade devant un président non, je dis l'unité que vous composez. Vous avez, vous avez parlé de plusieurs hommes. Est-ce que parmi la garde présidentielle, il n'y avait pas quelques éléments qui étaient dotés de grenades Non. Si, il y a des vidéos, monsieur Marcel. Ok. Il y a des vidéos. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que vous-même, vous, n'aviez pas des grenades avec vous Moi, je ne marche pas avec grenades après du président. D'accord. On a des vidéos. Le moment venu, on vous les montrera. Merci. à la garde présidentielle, qui était votre supérieur hiérarchique C'est Toumba. Voilà, donc aujourd'hui, le président de la République l'a instruit pour commander la Donc vous reconnaissez que vous, vous êtes l'adjoint direct de M. Toumba, même s'il n'y a pas un acte formel. N'est-ce pas Je ne le pas parce qu'il n'y avait pas d'acte. Très bien. On va venir maintenant pour euh, votre présence au stade du 28 septembre même si vous l'avez nié, mais il y a suffisamment de témoins qui confirment vous avoir vu au stade. Je ne vais pas revenir sur ce que le parquet a dit. Il a cité plusieurs noms. Moi, je vais juste euh, lire, si le président, bien entendu, me permet, sur la déposition de, de M. Jean-Marie Doré. ce Jean-Marie Doré dit, à la page de son procès verbal d'audition, à la page 2, dans ce groupe, cinq soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction, comme si je leur avais été signalé. J'étais dirigé par un soldat du nom de Marcel Guilavogui. Est-ce que vous reconnaissez euh, cette situation je ne reconnais pas ça. Vous connaissiez quand même Jean-Marie Doré, monsieur Jean-Marie Doré je Vous le, connaissiez Je ne le connais pas. Vous n'avez jamais vu monsieur Jean-Marie Doré Sauf à la télé. Ah Non. Quand je vous dis connaître, c'est pas genre vous êtes en relation personnelle. Mais quand vous le voyez dans la rue, vous pouvez le reconnaître quand même, n'est-ce pas Non, peut-être. Comment Peut-être, mais je ne l'ai jamais rencontré face à face. Je l'ai vu à la télé et c'est lui qui, vous, celui qui déclare ce que j'ai lu. Qu'en pensez-vous ah, Comme il est décédé, il devait venir témoigner. Oui, non, il est décédé, mais vous savez, il y a, la trace écrite de son audition. Ah, il s'est trompé de personne. Vous savez, la parole s'envole, l'écrit reste. Heureusement qu'il a été auditionné au, cabinet d'instruction. Je poursuis. Il s'est trompé. D'accord. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Marcel Guilavogui. Celui-ci m'a abordé en ces termes. C'est toi qu'on cherche depuis deux ans. Alors j'ai compris que, j'ai compris que il s'agitait des éléments de, de mot Ça non plus, ça ne vous dit rien. Reprenez la lecture là-bas. En résumé, il dit qu'il s'est rendu, vous l'avez dit que, il s'est rendu compte qu'il s'agitait des éléments de, de, de et que c'est vous qui étiez à la tête de ces éléments vous qui étiez le, chef de groupe qui est venu vers lui à l'enceinte du, stade. Est-ce que vous reconnaissez les faits euh, Je voudrais que vous relisiez ce que vous venez de dire. D'accord. Dans ce groupe, cinq soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction, comme si je leur avais été signalé. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Guilavogui Marcel. Qu'est-ce que vous en dites Ce n'est pas moi. Très bien. Toujours fait, Jean-Marie Doré poursuit à la page 3. Marcel Guilavogui a dit ceci. tu es un traître. Si l'un de ces chiens met pied à terre, je lance la grenade que je tiens dans la clinique et je brûle, et je brûle ta servette, et je brûle ta cervelle. Il l'a dit tout en brandissant l'arme. Ça, c'est à la clinique ambroise. Est-ce que vous reconnaissez les faits Vous reconnaissez cet état de fait Monsieur Tegoulou, le colonel, il vous a dit que je n'ai jamais dit ça à, lui-même la personne. Non, moi je parle de... La personne lui-même affirme que que je n'ai pas dit ça. Monsieur Jean-Marie dit... Non, il a, ce n'est pas moi, il se, C'est pourquoi je vous dis que ici, que c'est une confusion. Une confusion. Plusieurs partis civils vous ont également vu au stade en train de donner des ordres. Je n'ai pas compris. J'ai dit, plusieurs témoins et partis civils qui viendront vous confondre à la barre racontent la même histoire, que vous étiez bel et bien présent au stade. Pourquoi vous continuez à nier C'est vous, qui le dites que je nie, mais je dis que ma part de vérité. Voilà, Monsieur le Président, je crois que je vais m'arrêter à ce niveau et d'autres confrères prendront la suite. Je vous remercie de votre patience. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé encore la parole. Monsieur Marcel, dans le procès verbal d'interrogatoire du 3 novembre 2010, répondant à une question des magistrats instructeurs, à la page 6, vous avez dit ceci. Oui, je l'ai appris par la voix des ondes et par les éléments de notre régiment qu'il y a eu des morts au stade. Quels sont les éléments de votre régiment qui vous ont donné l'information je ne me souviens plus de leur nom. Moi, j'étais malade. Moi, c'est sur France 24 que j'ai visionné, les, journalistes parlaient. Est-ce que ces éléments-là étaient au stade Je ne sais pas, parce que je n'ai pas été au stade. Toujours dans l'ordonnance de renvoi, vous soutenez que c'est Aboubacar Diakité dit Toumba qui dirigeait l'intervention des gardes présidentiels au stade. Maintenez-vous cette déclaration Le mot soutien, là, c'est nous, nous sommes militaires. Hein. Soutien, là, veut quoi Vous avez affirmé alors avec certitude que c'est M. Aboubakar Diakité ditoumba qui dirigeait l'intervention des gardes présidentiels au stade. Ah, c'est lui-même qui a affirmé, parce qu'il a parlé sur RFI, tout le monde a entendu. Donc, c'est à la radio que vous avez appris j'ai appelé à la radio et immédiatement RFI a parlé et... Et quoi C'est ça, c'est comme ça. Vous avez dit et, eh, et quoi Et rien. Ah d'accord. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire du 3 novembre 2010, vous, vous affirmez avoir fait l'accident entre le 21 et le 23 septembre 2009. Vous pouvez nous donner une date exacte Maître, en sincérité, je ne me souviens plus de la date. Mais j'ai fait accident et je suis parti à la clinique ambroise. C'est ce que je retiens. Est-ce que, après votre accident, vous étiez en contact avec euh, les éléments de votre régiment Je n'étais plus en contact. Pourtant, vous dites que vous étiez au bureau. J'étais dans ma chambre de repos, au, milieu, au service. Ce qui est curieux est que le colonel Moussa Kamara a reconnu ici à la barre que vous étiez effectivement au stade ce jour 28 septembre. Qu'en dites-vous Maître, je crois qu'on a, a, répondu à cette question depuis avant-hier. Vous pouvez reprendre aussi, monsieur. La répétition est l'âme du procès pénal. Monsieur Tegro, le colonel, n'a pas une précision de ma présence. Hmm, d'accord. Il dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemble à Marcel, qu'il a vu quelqu'un à la rentrée du stade, et il répète encore qu'il a vu quelqu'un de loin qui ressemble à Marcel. Monsieur Kigoro a affirmé ici qu'il signe et persiste que, que vous étiez effectivement au stade ce jour 28 septembre. C'est pas moi. Ah, d'accord. Ce qui est encore constant, c'est la déclaration de M. Jean-Marie Doré vous concernant. Qu'en dites-vous M. Jean-Marie Doré m'a confondu peut-être, pas moi. Vous dites que vous n'étiez pas au stade ce jour-là, mais dans le procès verbal d'audition de M. Toumba Diakité, il est dit ceci. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. Qu'en dites-vous Ce n'est pas moi. Il il y a une confrontation entre moi et lui. C'est pas vous C'est pas moi. Ah, d'accord. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. Je poursuis. Hein. Mais comme ils étaient nombreux, à chaque fois que je dépasse un groupe, ils reprennent les tirs. Finalement, ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. Ça veut dire que c'est vous qui avez tiré sur les manifestants dans l'enceinte du stade, d'après M. Toumba. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas été. Vous n'avez pas été au stade Affirmatif. Dans votre procès verbal d'audition, vous avez dit, est-ce que étiez-vous à l'une des questions des magistrats instructeurs Vous avez affirmé ceci. Je l'ai appris par la voix des ondes. Qu'est-ce que vous avez appris par la voix des ondes La voix des ondes, le Oui. Ah, c'est les journalistes qui parlaient de l'événement du 28 septembre. Qu'est-ce qu'ils racontaient Il y a eu des morts, y a eu des morts. Oui. Et quoi encore La voix, moi c'est ce que j'ai appris, de les, morts, les viols, c'était pas. C'est comme ça ils ont parlé. Mais c'est quand même curieux parce que M. Toumba, lors de son interrogatoire, a toujours affirmé avec certitude que vous étiez au stade et que c'est vous qui avez tiré sur la foule. Ça, c'est selon lui, mais moi, je n'ai pas été au stade. Vous n'avez pas été au stade Affirmatif. Vous étiez à l'été J'étais malade couché. Ok, merci Monsieur le Président. Je vous remercie Monsieur le Président. Monsieur Marcel. Euh, sur euh, une question qui vous a été posée par euh, les gendarmes. vous avez cité six personnes appartenant à votre régiment commando, donc à la garde présidentielle, qui ont participé aux événements du 28 septembre. Ils ont, euh, vous avez cité premièrement MDL Mamadou Alpha Baldé, sergent-chef Sekou Fofana, Mamadou Alpha Baldé, vous avez précisé, premier secrétaire. Sergent-chef Sekou Fofana, deuxième secrétaire. Sergent-chef CC Raphaël Haba, Caporal Augustin, Sergent-chef Fode Dian Sissé, Sous-lieutenant Fille de Feu Macambo. Je parle du procès verbal de la gendarmerie <clears throat> numéro 30 du 20 mai 2010. Comment vous avez pu citer ces six personnes qui étaient au stade le 28 septembre si vous-même, vous, n'en étiez pas Ces hommes-là ont été cités sous pression de tortille. J'allais même mourir. J'étais suspendu. <clears throat> Il fallait citer les noms pour me pour, sauver ma vie. Mais ceci-là, je, n'ai pas cité de noms à ma conscience. Et j'ai signé ce procès verbal sans lecture et avec pression. Je n'avais pas d'avocat ni rien. J'étais suspendu plus de 4 heures. J'ai failli même perdre mes, mes deux bras. Torture ardente. J'ai fait trois mois au PM3. Donc, c'est étant suspendu qu'on vous a posé cette question À lutter même, de passer. Est-ce que ce sont ces six personnes seulement que vous connaissez au sein de la garde présidentielle Moi-même, je ne sais même pas s'ils sont de la garde présidentielle. J'ai cité les noms comme ça. Est-ce que MDL Mamadou Alpha Baldé, le premier secrétaire, faisait partie de la garde présidentielle. Ah, il était secrétaire de Toumba. Est-ce qu'il faisait partie de la garde présidentielle C'était un secrétaire. Voilà. C'était le premier secrétaire. Est-ce que le sergent-chef Sekou Fofana était le deuxième secrétaire à la garde présidentielle Non, lui, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas ah. Pourtant, vous l'avez cité. C'est ce que je vous dis maintenant. Vous l'avez cité au hasard. J'ai cité seulement pour que je, sauve ma vie. Sergent-chef Sekou Fofana. Et si on prouvait que sergent-chef Sekou Fofana faisait partie de la garde présidentielle ah, Je ne sais pas. S'il faisait partie, il faisait partie, mais moi j'ai dit comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas cité comme ça J'ai cité sous pression, sous torture. Sous pression, sous torture Oui. Est-ce que le sergent-chef C.C. Raphaël Haba faisait partie de la garde présidentielle Oui. Pourquoi vous l'avez cité ah, son nom est venu parce que, comme ça, je l'ai cité. Comme ça Oui. Le caporal Augustin. Non, je, lui, je connais, Est-ce qu'il fait partie de la garde Non, je ne le connais pas. Pourquoi vous l'avez cité J'ai cité comme ça, même si tout de suite là, tu peux citer des noms, caporal Mamadouba, c'est tel, tel, tel, pour que je quitte. J'étais entre la mort et la vie. Et le servant-chef Gian Sissé Non, je ne me souviens pas. Il ne fait pas partie de la garde Je ne me souviens pas. Et le sous-lieutenant fille de feu Macambo Vous voyez, je, bon, ne peux pas, il n'y a pas trop de rapport, mais je la voyais. Est-ce qu'elle faisait partie de la garde présidentielle Peut-être elle travaillait avec d'autres bureaux, mais je la voyais. C'est une cousine. Pourquoi vous l'avez citée Ah, c'est venu comme ça. Donc, vous avez cité ces personnes pour qu'elles soient arrêtées et soumises aux mêmes conditions que vous seulement Pas, pas du tout. Alors pourquoi vous les avez citées On m'a forcé de dire seulement les noms. Si je ne dis pas des noms, qu'on va, qu'on va me tuer. C'était le mot. Tu vas mourir ici. Si tu ne dis pas un nom, tu vas mourir si tu ne descends pas. Il faut sauver sa vie. Donc vous aviez peur de, la mort et c'est pourquoi vous n'avez pas, vous n'avez pas dit la vérité Pourquoi vous n'avez pas cité Tumba ce jour Citer le nom de qui Tumba Tumba Ah, lui déjà, il, il, s'est déjà cité à la radio. On n'a pas besoin de le citer. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Tchiboro ce jour son nom, son nom ne m'est pas paru à, l'instant où j'étais en train d'être torturé. Sinon, vous l'auriez cité Bon, comme vous le dites. Non, si son nom était venu dans votre esprit, vous l'auriez cité. si c'est venu dans l'esprit, là-bas, j'allais le citer. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas cité le colonel Pivi Je n'ai pas pensé, mon esprit n'est pas parti en lui. Sinon, vous l'auriez cité aussi. Je n'ai pas de réponse pour cette question. D'accord. C'est la famille. Que répondez-vous des accusations faites par euh, le commandant Abouakar Sidi Diakité quand ce dernier affirmait que c'est Marcel Guilavogui qui a pris certains éléments de la garde présidentielle pour se rendre au stade Ils nous ont rejoints à la porte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Arrivés au stade, ils ont tiré sur la foule Lorsque j'ai demandé d'arrêter les tirs, ils n'ont pas obtempéré. Marcel Guilavogui avait blessé tous les leaders politiques. Que répondez-vous Ce n'est pas oh. moi. Y avait-il un, second Marcel Guilavogui euh, au sein de la garde présidentielle Je ne sais pas. Je vous pose la question. Non, je ne sais pas. C'est une réponse. Étiez-vous de la garde présidentielle Oui. Alors, il s'agit de vous, pas d'une autre personne Je ne sais pas. Est-ce que Toumba peut se tromper de vous Oui. Il est là, hein Vous serez confronté. C'est ça. Vous, vous, acceptez la confrontation Mais il, il le faut. D'accord. Que répondez-vous toujours des accusations faites par Toumba que c'est Marcel Kilavogui, le capitaine Moussa Dadis Kamara, le colonel Claude Pivy, Joseph Makambo, je ne connais pas son grade, et Georges Théodore Kourouma, qui auraient supervisé les événements du 28 septembre. Que répondez-vous Je n'ai pas de réponse. Moi, je n'ai pas été au stade. Vous refusez de répondre. Je n'ai pas compris. Il vous accuse. Il m'accuse, mais c'est une allégation. Vous ne répondez pas. D'accord. J'ai déjà répondu. D'accord. Le tribunal tirera toutes les conséquences. Que répondez-vous également des accusations faites par les leaders politiques qui déclaraient que c'est Marcel Guilavogui qui aurait menacé de faire sauter la clinique ambroise Paré si un seul d'entre eux était admis Quelle est votre réponse J'ai déjà répondu que ce n'est pas moi. Donc c'est un autre Marcel Guilavogui Je ne sais pas. Au sein de la garde présidentielle Je ne sais pas. Mais selon vous, pourquoi tous ces gens-là vous accusent d'avoir participé aux événements du 28 septembre C'est étonnant. Parce qu'il valait coûte à coûte que Dadis quitte au pouvoir. Tous ceux qui sont à côté de lui, il faut les salir. Donc tous ceux qui sont à côté, du, à côté de Dadis, il faut les salir. Oui. Est-ce que Sekouba Konate a été sali Sekouba Konate? Oui. Je ne sais pas. Voilà. Il n'a pas été sali. Est-ce que le Premier ministre a été sali Je ne sais pas. Il n'a pas été sali. Est-ce que les autres membres du gouvernement ont été salis dans cette affaire Les membres du gouvernement Personne. Sauf les deux ministres chargés de la sécurité. Et le ministre de la Santé hmm? Ils sont quatre. Oui, si ah. le, service de sécurité est sali, le pouvoir, ce pouvoir n'a plus de sens. Ce pouvoir n'a plus de sens, selon vous. C'est la sécurité qui rend le président. Un président ne peut pas marcher jusqu'à Madrid, en Guinée. Seul. Est-ce que, est que vous aviez des antécédents avec les leaders politiques Moi, ces leaders-là, je n'ai jamais rencontré un leader face à face. C'est à télé que moi je vois ceci. Donc il n'y avait pas d'antécédents entre vous Je ne les connais pas. Est-ce qu'il y avait des antécédents entre vous et le commandant Toumba Sauf maintenant. Non, avant. Non. Non. Est-ce qu'il peut vous accuser gratuitement en tant que euh, supérieur hiérarchique, vous avez dit qu'il vous a toujours, il, il, vous a toujours bien traité, non Oui, il peut m'excuser parce qu'il l'a déjà fait. Il l'avait déjà fait Il l'a déjà fait. Est-ce que avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité vous aviez accusé dans une autre affaire J'ai pas compris. Est-ce que, avant les événements du 28 septembre, le commandant Toumba Diakité euh, euh, vous, vous, a accusé dans une autre affaire Moi, je n'ai jamais été à la police ni à la gendarmerie. Est-ce que vous avez connaissance d'une plainte formulée contre vous par le commandant Toumba Diakité Non. Voilà. Donc, il n'avait aucun intérêt à vous accuser. Pourquoi vous êtes indexé par tout le monde, selon vous Le moment venu, euh, sous confrontation, vous le serez. D'accord. Même le colonel Tcheboro vous a accusé ici. Il a dit qu'il vous a rencontré à la porte du stade. Quelle est votre réaction J'ai bien dit que M. Tcheboro s'est confondu de moi. À ses déclarations, ce n'est pas moi. C'est un autre. D'accord. Vous avez déclaré ici que certains veulent se venger de vous. Quels sont ceux qui veulent se venger de vous et pourquoi Vous dites Vous avez déclaré ici, la dernière fois, que certains voulaient se venger de vous. C'est pourquoi vous êtes là. Et quels sont ces gens-là et pourquoi ils ont voulu se venger de vous ah, peut-être comme je suis neveu de Dadis, c'est tout Parlez fort. Peut-être comme je suis neveu de Dadis. C'est à cause de ça seulement Ah, peut-être. J'ai suivi sur RFI le général Sekouba qu'on a été insulté Dadis. Il insultait. Donc moi qui est son neveu, comment il ne va pas me trimballer comme il vaut comme il faut. Tous les Guinéens ont entendu ça. Le général quoi qu'on a été insulté, le président dadis dans les ondes. Bon, ça c'est entre eux. Euh, je veux savoir, est-ce que vous êtes le seul neveu de Dadis ou le seul proche de Dadis Je ne sais pas. C'est pour moi que je connais. Oui. C'est vous qui êtes son neveu dans la vie Vous dites C'est vous seul qui êtes son neveu dans sa famille Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des preuves que tous les proches de Dadis ont été arrêtés par le euh, général Sekouba Konate Moi, je suis parti trouver des officiers arrêtés même au PM3. Lesquels euh. Vous pouvez les citer Ces officiers qui, sont bon, Il y avait Gounou Sangaré. Sangaré, c'est Monsieur Sangaré. Est-ce que c'est un frère de, du, du capitaine Moussa Dadis Bruno Sangaré était intendant particulier du président. Qui encore J'ai trouvé aussi euh, le gendarme là. Euh, euh, C'est pas le gendarme là qui qu'on parle. On avait cité son nom ici. Bon, passons. Euh, la dernière fois, vous avez dit que les gens qui sont impliqués dans cette affaire sont libres pendant que vous, vous étiez, vous, vous êtes euh, en détention. Est-ce que vous pouvez citer ces gens-là Monsieur le Président, je vais prendre un peu de dos, s'il vous plaît. Oui, je reviens sur la question. La dernière fois, vous avez déclaré que... J'ai la parole, encore. Le président m'a dit de continuer. Ah, il prend son produit. Ah, d'accord. Il se force. C'est un malade. Ah. C'est un malade, monsieur le président. courage. Il s'efforce. C'est bon Merci. Vous avez déclaré la dernière fois que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire sont au dehors pendant que vous êtes en détention. Est-ce que vous pouvez citer ces gens-là Parce que si nous sommes là, c'est pour connaître ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Comme nous, on est militaires, hein Oui. Impliqués, accusés ou quoi, mais pour moi, ici, j'étais en prison 13 ans sans jugement. C'est à la barre ici qu'on envoie des gens qui disent qu'ils sont venus pour le jugement du fait que les 13 ans que nous avons passés en prison sans jugement, et aussi viennent sur ce jugement. C'est dans ce sens que j'ai parlé ainsi. Est-ce que vous pouvez citer ces gens qui sont impliqués dans cette affaire Impliqués, et qui n'avaient pas été arrêtés par euh, la justice. Les accusés parce que vous voulez, vous voulez dire qu'impliqués ici, je ne sais pas comme vous voulez déterminer moi. Ceux qui ont participé aux événements du 28 septembre et qui n'avaient pas fait l'objet d'arrestation. Je, je, ne connais pas les gens qui ont participé au 28 septembre. Donc c'est vous seul qui avez participé Je n'ai pas participé. D'accord, ni et tout. Vous avez dit que euh, euh, euh, quand vous avez fait l'accident, votre langue euh, a été coupée. Comment vous avez pu parler au médecin avec une langue coupée Et c'est moi j'ai parlé au, médecin Oui, vous aviez parlé au médecin. J'ai dit que j'ai parlé au médecin. Je, n'ai pas dit que j'ai parlé au médecin. Moi, je ne connais pas ce qui s'est passé pendant mon... mon je ne sais pas même pas. Je n'ai pas parlé au médecin. Vous avez reconnu ici la dernière fois que c'est le président de la transition qui commandait sa garde. Est-ce que cela veut dire que c'est lui qui a envoyé la garde au stade le 28 septembre Je ne sais pas. Il est là Mais c'est lui qui commande la garde. Il commande tout le monde, même pas la garde. Il commande le pays. Voilà. Est-ce que un seul élément de la garde pouvait se rendre au stade sans ses ordres Je ne sais pas. En vertu du commandement militaire, est-ce qu'un seul élément avait le droit de se rendre au stade sans l'autorisation du, commandant Un bon militaire reçoit les ordres de son chef avant d'agir. Voilà. Est-ce que ce jour, vous aviez reçu l'ordre Je n'ai pas été au stade. Est-ce que vous êtes un bon militaire Cela dépend de ceux qui me... Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes un bon militaire Je suis un bon militaire. Voilà. Donc si vous êtes allé au, stade, c'est parce que vous aviez reçu l'ordre. Je n'ai pas été au stade, maître. Continuez, Annie. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident À qui Je n'ai pas fini. Il ne faut pas qu'on bâcle. Hein. Non, non, non. Quels sont ceux qui vous ont secouru au moment de l'accident Je me souviens plus. Moi, je me suis retrouvé à la clinique et j'ai suivi les soins. On m'a déposé. Même Toumba est venu à la clinique, celui que j'ai reconnu. D'accord. Sur une question euh, posée par le pôle des juges d'instruction relative euh, à votre euh, présence à la réunion qui s'est tenue la veille des massacres au stade, vous avez répondu que vous ne vouliez, vous ne vouliez même pas que le président Dadis soit informé. Qu'est-ce que cela veut dire c'est moi qui ai décidé ainsi, j'ai agi comme ça. Vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez au stade Qu'il soit informé que je sois où Vous ne vouliez pas qu'il soit informé que vous étiez à la réunion ou bien que vous étiez au stade Je n'ai, pas dit ça. Qu'est-ce que cela veut dire Vous Ne vouliez pas que le président soit informé de mon accident. De votre accident Oui. Pourquoi C'est comme ça, j'ai décidé comme ça. Sur une question euh, du pôle d'instruction relative au Colt 45, vous avez déclaré que c'est le président d'Addis et le ministre de la Défense qui vous ont doté cette arme-là, le Colt 45. Est-ce que vous confirmez ça encore Affirmatif. Voilà. Ah, je voudrais savoir euh, euh, à, quelle date ils vous ont donné ce Colt 45. Je n'ai pas la date là dans la tête. Est-ce que c'était au mois de septembre 2009 Non. Ah, une garde ne peut pas avoir, ne peut pas garder un président sans armes. Est-ce que euh, la remise de ce Colt 45 a été sanctionnée par un papier non. Par un acte. Ça a été distribué. Ça a été distribué. Oui. Est-ce que vous aviez émargé sur un registre pour euh, justifier que vous avez reçu le Colt 45 et vous avez reçu tant nombre de munitions Non. Comment ça se fait normalement, militairement Comment ça se fait La remise d'une arme avec des munitions, comment ça se fait Dans les règles. C'est le président Kadhafi qui avait envoyé les armes et le général Sekouba Konaté a divisé en deux, en deux groupes. Donc, ils ont envoyé pour moi que voilà ta dotation. C'est ce que qui a été fait. Je demande militairement comment la remise se fait, la remise d'une arme et des munitions, comment ça se fait Je ne sais pas. Vous ne savez pas Je ne sais pas parce que je ne suis pas en matière de distribution d'armes. Toutes les fois que vous avez reçu des armes, vous n'avez jamais émargé. Audit Toutes les fois que vous avez reçu des armes et des munitions, vous n'avez jamais émargé. J'ai reçu que le PMK et code 45. Je n'ai pas reçu d'autres armes. Je demande si vous aviez émargé sur un papier. Non. Voilà. Est-ce qu'on vous a demandé de déposer les munitions qu'on vous a dotées à quel moment Après les événements. Est-ce qu'on vous a demandé de déposer vos armes et les munitions que vous aviez Personne m'a demandé de déposer une arme. Personne Oui. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, vous détenez ces armes Non. Où sont-elles Ces armes ont été prises chez moi. Par qui Par des militaires, la gendarmerie, je ne sais pas, parce que j'étais en prison, ils ont pillé chez moi, J'ai tout ramassé. J'ai bien dit dans le premier jour de ma comparution. Et j'ai déclaré à la gendarmerie. D'accord. Sur une question euh, posée à, comment dirais-je, j'allais dire que répondez-vous à la déclaration d'une partie civile du nom de Talatou Garanke Diallo qui déclare j'ai pu identifier deux bérets rouges dans ce mouvement, Toumba Diakité et Marcel. Et plus loin, il déclare Je précise que Toumba était en compagnie de Marcel avec d'autres bérets rouges au moment des faits. Quelle est votre réponse Ça, c'est une confusion. Je tire. Je suis de l'autre côté. Je suis de là. Je suis avec Toumba. Toumba dit que j'étais avec, c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a fait. Et je suis avec lui encore. Ça, c'est une allégation. Ça, c'est pas Toumba qui l'a dit, c'est une partie civile. C'est ce que je dis. Tu peux pas être là, tu es là, encore tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tous à Marcel Bon Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, page 25.113, une victime a rapporté avoir été amenée directement au camp Alpha Yaya Diallo avec une vingtaine de femmes et d'hommes elle a été séquestrée pendant trois jours au troisième étage d'un bâtiment militaire et a été violée par plusieurs hommes, dont, elle, dont un qu'elle a identifié comme s'appelant Marcel, qui de surcroît l'ont photographié et filmé. Quelle est votre réaction Troisième étage. Oui, dans un bâtiment militaire au camp Alfaya là-bas, au troisième étage. Nous, on n'habitait même pas à, une maison qui fait trois étages. À forte raison, violer une femme ou frapper une femme. Non. Marcel, vous êtes marié, non Marié, père de quatre enfants. Voilà. Ce n'est pas dans votre domicile conjugal que vous pouvez amener une femme. C'est ailleurs, dans un autre bâtiment. Le bâtiment où... Est-ce que vous reconnaissez ça Non. D'accord. Selon le colonel Pivi dans son procès verbal d'interrogatoire devant la gendarmerie du 30 avril 2011, une semaine après le carnage du 28 septembre 2009, il serait venu au soir, aux environs de 20 heures, voir le président Moussa Dadis Kamara, qui était avec le général Kolka et le commandant Manju Dubaté, à qui il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre, entre autres, lieutenant Marcel. Pivi aussi vous accuse. Il a demandé autorisation au capitaine Moussa Dadis Kamara de vous mettre aux arrêts. Quelle est votre réaction C'est ma première nouvelle. Je n'ai jamais été intimidé ou entendu qu'il faut arrêter Marcel. Plus loin, il ajoute, au dire des gens, Toumba était avec son équipe au stade du 28 septembre, y compris son adjoint. Et je confirme que j'ai bel et bien vu son adjoint lieutenant Marcel Guilavogui le lendemain bien portant. Quelle est votre réaction je n'ai pas été au stade. Vous n'avez pas été au stade. Mais le lendemain, vous étiez bien portable. Vous je êtes d'accord Je me souviens plus de cette date que j'étais au bien portant. Je n'étais pas sorti. Je poursuis sur une question posée par ma consoeur en ce qui concerne les déclarations de feu Jean-Marie Doré, paix à son âme déclaré déclarait Un des soldats a dit à Marcel Guilavogui Je lui loge deux balles dans la tête. Et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Kundara pour y être égorgé. Le soldat dit, et s'il fuit Marcel lui répondit, s'il le fait, coupe-lui les arrêts. Vous vous souvenez que vous avez dit ça à ce soldat à l'endroit de feu Jean-Marie Doré Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous, parce que Jean-Marie Doré n'est pas là. D'accord. Euh, j'arrête ici pour permettre à mes confrères de continuer, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Gulabogui, vous étiez très proche du président d'Addis, adjoint direct de Monsieur Toumba Diagité. Est-ce que quand le président sort, vous êtes toujours avec lui ou bien des fois vous êtes absent Quand le président sort de la présidence, nous le suivons. Ok. Avant les événements du 28 septembre, le président Dadis était au Fouta. Est-ce que vous étiez avec lui Je n'ai pas compris. Avant les événements du 28 septembre, le président Dadis était au Fouta. Est-ce que vous étiez avec lui Lorsqu'il est parti au Fouta Oui, c'est la question. C'est pour vous dire que j'étais malade. Je n'ai pas été au Fouta. D'accord. Votre chef, euh, M. Toumba Diagite, son interrogatoire à la date du 23 mars 2017, avant-dernière page, au niveau du deuxième paragraphe, il dit ceci. Arrivé au pont de Madina, où il y avait un important dispositif de sécurité, je me suis mis à observer. Marcel était là avec ses hommes. Est-ce que vous confirmez cela Non. Vous étiez où à ce moment précis J'étais dans mon lieu de service, sur mon lieu de, repos. Vous êtes chargé, euh, Toumba est votre patron. Lui, il est sur le terrain. Lui, il dit au niveau du pont de Madina qu'il vous a observé. Vous vous dites que vous étiez à votre service. Où était votre service alors Au Calfaire. Donc quand votre patron sort, vous avez un autre service. Un patron, doit, quand il bouge, il doit bouger avec ses hommes. D'accord. Est-ce que vous connaissez Vous connaissez Alpha Amadou Baldé Oui. Est-ce qu'il y, a des problèmes entre, y avait des problèmes entre lui et vous Il n'y avait rien entre nous. Il était secrétaire de Toumba. Très bien. Lui aussi, son procès verbal d'interrogatoire en date du 2 novembre 2010. Également, il dit ceci. Monsieur le Président, excusez-moi. Quelles sont vos connaissances, connaissances qui ont participé à ces événements Il répond, je ne peux le dire. Le lieutenant Toumba, quant à lui, a dit devant moi, devant la commission d'enquête internationale, qu'il s'était bien rendu au stade avec six gardes-corps. On a cité les six gardes-corps, parmi lesquels il y a Zano Kourouma, c'est Raphaël Haba et Guilabogui. Est-ce que vous confirmez que vous étiez avec lui au stade C'est pas moi. C'est pas vous Qui vient témoigner. D'accord. Monsieur Claude Pivier, lui aussi, vous avez des problèmes avec lui C'est un grand frère. Il n'y a jamais de problème entre vous Pas de problème. Très bien. Lui aussi, il dit ceci. il cherche la date du PV. Son procès verbal du 10 septembre 2014. Il dit ceci. Je ne puis vous le dire. Cependant, à mon arrivée au camp, les militaires de mes unités réagissant, réagissaient, et exprimaient leur mécontentement face aux unités qui se sont rendues au stade. Ce sont eux qui ont parlé de Toumba, de Marcel. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous, comment vous réagissez par rapport à ça Ce n'est pas moi, comme il est là, il n'a qu'à envoyer ces militaires-là qui ont parlé de moi. Il n'a qu'à citer leur nom. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui, comment pourrez-vous expliquer que face à des témoignages concordants sur votre présence en différents lieux, le stade, euh, la clinique et autres, de votre côté, il est très difficile d'obtenir une traçabilité, par exemple au niveau de l'accident. Comment pouvez-vous expliquer cela Je n'ai pas compris la question. Par exemple, au niveau de euh, l'accident, dans votre PV du 3 novembre 2010, vous avez indiqué que vous avez dit de libérer la personne, euh, l'auteur de, de l'accident, le taximètre. Sans preuve. Comment on peut l'expliquer ici ah, le taximètre qui a fait accident avec moi Oui, qui un accident grave, vous avez eu la langue sectionnée. Et magnanimement, vous avez dit de le libérer. Comment pouvez-vous expliquer cela Oui, c'est un pauvre citoyen. il était, il était à la clinique là-bas. On pourrait le comprendre. Qu'en est-il alors au moins l'établissement d'un constat Il n'y a pas eu de constat. Tout le monde était blessé. la clinique a pris soin de lui. Donc euh, j'ai donné de le laisser, moi j'ai pas de le laisser partir. Bien. Un peu curieux tout de même. C'est un pauvre citoyen. Eh, est-ce que vous pouvez, pour nous permettre d'avoir une certaine lisibilité, de nous dire un peu sur votre parcours médical dès cette date-là au petit matin du 28 septembre Les médecins rencontrés, au moins un nom ou euh, les établissements hospitaliers Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement, brièvement, les grands éléments de votre parcours médical, de l'accident au 28 septembre Je n'ai pas de réponse pour cela. Je vous remercie. Toujours, euh, poursuivre avec mes questions. Vous habitez le camp, n'est-ce pas J'habite au camp Alpha. Avez-vous été témoin de la présence d'autres forces parallèles des recrues qui ne soient pas les 100 personnes que vous citez dans votre PV d'interrogatoire du 3 novembre 2010 Maître, je vous comprends très mal. Est-ce que vous avez eu connaissance de la présence des recrues au camp, puisque vous y habitiez la présence des recrues, non. Est-ce que ces personnes-là, ces forces parallèles ne vous ont pas accompagné au stade Je ne sais pas. Je n'ai pas été. Est-ce que... Bien, <laughs> la Cour va apprécier. Moi, mon rôle, c'est de poser des questions. Est-ce que les jours qui ont suivi, en compagnie de ces recrues-là, vous n'avez pas été auteur de tortures ou d'autres actes Je n'ai pas compris. Est-ce que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, seul ou en compagnie de ces personnes-là, vous n'êtes pas, n'avez pas été rendu coupable d'actes de torture ou de pillage ou autre Je n'ai pas fait. Merci. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'ensemble de ces dénégations ne sont que des alibis pour masquer le fait que vous étiez présent au stade, dans des cliniques ou dans certains lieux de torture. Je n'ai pas fait. Merci, Monsieur le Président. Je vais <laughs> m'arrêter là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes convaincu quand même il y a eu des morts et des blessés lors des événements du 28 septembre 2009. J'ai vu à la télé. Très bien. Est-ce que vous avez déploré ces événements Bien sûr. Bien. bien. Monsieur Marcel, est-ce que lorsque vous avez été admis à la clinique Ambroise paris est-ce qu'on vous a arrêté dans un registre physique Un registre physique, physique La façon dont j'étais, je n'ai pas contrôlé à tout cela. Très bien. Qui vous a donné ordre avec vos éléments de vous rendre au stade. Est-ce que c'est le capitaine Daris ou bien c'est le commandant Toumba je, pars, je, dis que je ne suis pas parti au stade. Comment quelqu'un peut me donner d'ordre Très bien. Est-ce que vous avez vu les camions Pardon, que connaissez-vous des camions qui ont transporté les corps au camp Samori Je n'ai pas vu. Bien savez-vous des tortures, des viols en série au camp Alpha Yaya Diallo et ceux qui étaient dans un conteneur Que savez-vous de ces situations-là J'ai pas vu, je n'ai jamais vu un conteneur au camp Alpha où on peut mettre un être humain. Très bien. Que pouvez-vous nous dire des tortures pendant dix jours au camp Kundara Je n'ai pas assisté à ça. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms seulement de vos 120 éléments. Parce que vous aviez au moment des faits 120 personnes. Est-ce que vous pouvez donner deux non seulement Les chiffres, les chiffres là, je ne connais pas. Très bien. À l'audience du 12 octobre 2022, vous avez déclaré en substance, c'est ceux qui voulaient du capitaine Dadis qui vous ont arrêté. Quels sont les militaires et les civils qui voulaient du capitaine Dadis C'est de vous, hein Je ne sais pas. Je face à une nouvelle transition. Oui. Alors, est-ce que vous vous, rappelez que vous avez donné quelques noms Feu général Cham, le général Sekouba Konaté et le général Baldé. Est-ce que vous vous rappelez de cette partie Ce sont eux qui m'ont arrêté. Pourquoi ils vous ont arrêté Je ne sais pas, parce qu'ils m'ont arrêté pour une première fois pour rébellion. Très bien. Que savez-vous des tirs au camp Alfaya Diallo lors de la tentative d'arrestation du commandant Toumba Là, je vous rappelle, c'est le commandant Pivi qui déclare cela. Que savez-vous de ces tirs nourris Parce qu'on a voulu arrêter Toumba, il y a eu des tirs. Que savez-vous de ces tirs-là C'est ma première nouvelle. Bien, c'est consigné dans un procès verbal. Hmm. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer que les jeunes qui étaient à Kalea, Forêt Kalea, ont été formés par des instructeurs israéliens sur le financement de Bélis hommes d'affaires franco israéliens Est-ce que vous pouvez confirmer cela je ne suis pas parti à Kalia eh, pour voir les Israéliens, ce que vous venez de citer là. ça ne me concernait pas. Très bien. Est-ce que quand même vous étiez informé que ce sont des Israéliens qui formaient les jeunes de Caléa Est-ce que vous étiez informé de cela J'ai entendu qu'il y a la formation, mais les Israéliens, je ne suis pas au courant. Qui vous a donné cette information Chacun partait, chacun donnait. il y avait le recrutement. Quand il y a eu le recrutement, tout militaire. Très bien. Ça sera même tout le monde, tout le pays. Alors, est-ce que vous savez que le commandant Toumba a fait une telle déclaration dans son procès verbal du 23 mars 2017 Consigné, page 5, paragraphe 2. Est-ce que vous le savez Je reprends. Est-ce que vous savez, cette déclaration disant que ce sont des Israéliens qui ont formé les jeunes de Caléa. Est-ce que vous savez, cette déclaration a été faite par le commandant Toumba dans son procès verbal ah, Celui qui l'a dit, c'est pas moi. Merci. est-ce que ces jeunes venant de Caléa étaient au camp le 25 septembre 2009 Je dis bien le 25. Parce que vous étiez au camp. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Très bien. Est-ce que vous savez que les massacres du 28 septembre 2009 ont été planifiés sur le plan humain, sur le plan armement, sur le plan logistique. Est-ce que vous le saviez Je ne le savais pas. Bien, c'est consigné aussi. le moment venu, je vais produire le PV du commandant Toumba, il est là. Quelle relation vous avez avec le capitaine Gono Sangare Gono Sangare. Vous connaissez Gono Sangare Oui. Vous dites Il était l'intendant. Vous le connaissez Je le voyais. Vous le voyez Oui. Très bien. Et est-ce que vous connaissiez son domicile parce que vous avez quitté le camp, vous êtes en prison. Je n'ai jamais été chez Gono Sangaré. Bon. Vous ne connaissez pas son domicile au camp Je ne connais pas. Très bien. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous êtes parti à 7 heures du matin chez le commandant Toumba Diakité. Est-ce que vous partez là-bas Vous êtes parti là-bas Non. Ferme. Vous êtes ferme Je n'ai pas rencontré. Bien. Pourtant, dans son procès verbal du 23 mars 2017, noir sur blanc, le commandant confirme, vous étiez chez lui à 7 heures et vous l'avez réveillé. Vous l'avez réveillé, non Je n'ai pas été chez lui. Bien. Bien. Est-ce que vous pouvez vous rappeler du, commandant du camp Alpha Yaya au moment des faits C'était notre ancien. C'est qui Le doyen Diamankan. Très bien. Est-ce que ce commandant-là n'a pas, pas pris un contingent de la Numba et des camions et il a mis tout ça à votre disposition. Est-ce qu'il ne l'a pas fait Sincèrement. Là, vous n'êtes pas au stade. Est-ce qu'il ne vous a pas remis des camions, la Numba et des éléments et des munitions non, non seulement je n'ai pas été au stade, mais cette allégation, cette phrase d'abord ne peut pas être... Euh, c'est pour vous dire que... Non, je ne dis pas la phrase de vous, hein. c'est une question. C'est ce que je dis. Hmm. Je vais m'expliquer. Oui. Du camp du BSC, c'est du bataillon spécial de Conakry, est composé de l'artillerie, du bataillon char, la portion centrale, le service euh, de tenue qui est l'usine militaire, la poste centrale a la première compagnie, deuxième compagnie, troisième compagnie, la CCS, la cinquième compagnie. La Numba, ce sont des services qui s'occupent pour la réception des chefs d'État et faire des accueils pendant les fêtes militaires ou civiles en cas de nécessité. C'est ce qu'on appelle la Numba. En aucun cas, qu'un commandant prend les gens qui ont les instruments pour une mission, laisser la première, la deuxième, la troisième, bata de plus, prendre ceux qui ont les flûtes, envoyer dans tel mouvement. Très bien. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le commandant Toumba sur cette question Affirmatif. Bien. Également, lorsque vous êtes arrivé au stade avec vos hommes, il est clairement dit, vous avez tiré en rafale et les gens sont tombés. Qu'en dites-vous je n'ai pas été au stade. Comment je vais tirer à rafale sur les au stade Bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Euh, merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Monsieur Guinavogui, lorsque vous avez fait votre accident, qui vous a accompagné pour, vos soins, vos premiers soins Vous étiez accompagné de qui Je ne me souviens pas, mais quand je me suis réveillé, j'ai retrouvé Toumba. Vous vous êtes réveillé où À la clinique. Et vous avez fait combien de temps à la clinique pour les premiers soins J'ai dit, j'ai fait au moins à peu près 4 heures. Bon, comme ça, j'ai dit 4 heures, parce que je n'avais pas de montre, mais en tout cas, quand je me suis réveillé, ils ont attendu, ils ont commencé maintenant à coudre ma langue. C'est en ce temps que j'ai compris que ma langue est gâtée parce que j'étais complètement agité. On a fait affrontation. Le, taximètre a quitté son coin, il est venu me cogner. C'est moi qui conduisais. J'étais dans une petite voiture, seul. D'accord. Avez-vous demandé où vous a-t-on informé sur l'instrument qui a coupé votre langue Comment vous avez coupé votre langue Quel est l'instrument qui a coupé votre langue c'est par accident Oui, accident. Quel instrument a coupé votre langue Je ne sais pas. Puisque ce n'est pas la bouche, je veux dire, ce n'était pas les lèvres. Les lèvres n'ont pas du tout été touchées. Il n'y a que la langue. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal, si c'est quelqu'un qui a voulu et eh, que vous étiez dans le silence, que vous ne parliez pas, que ce soit leTC qui a coupé votre langue Ce que je sais, j'ai fait un accident. Je suis d'accord. Un accident de la circulation. C'est cela Un accident de circulation. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a coupé la langue pour ne pas que vous parlez Non. D'accord. Et comment votre famille a-t-elle été informée de votre accident Madame, à chaque fois, il envoie mon manger dans mon lieu de service. Donc j'ai dit, oui. à quel moment votre famille a été informée que vous avez été victime d'un accident À quel moment Je ne me souviens pas de l'heure, mais quand madame est venue me, envoyer mon manger, c'est il a compris que j'ai fait un accident. Le jour où vous avez fait l'accident, vous êtes parti à l'hôpital. Quatre heures après, vous retournez à domicile. Qui vous avez trouvé à votre domicile Pas à mon domicile. J'étais parti dans mon lieu de service. Alors, ça veut dire qu'en ce moment, vous étiez déjà prêt. Vous étiez à même de travailler, c'est cela Vous quittez l'hôpital. Au lieu de vous rendre à vos domiciles, à côté de vos proches, vous retournez au travail, c'est ça Après l'hôpital, je suis parti au lieu de service. C'est ce que j'ai dit. Vous étiez pour y travailler, c'est cela, non Pas pour travailler. Pour faire quoi Pour Parce qu'ils m'ont dit de ne pas faire des mouvements, de ne pas trop être agité, pour, ne pas que les gens, les gens, il ne faut pas que les gens me dérangent pour euh, le dialogue, donc euh, de, rester calme. Ah, vous pensez qu'en restant à votre lieu de travail, vous vous reposez Oui. Ah. C'est des consignes qui avaient été données pour qu'on ne vous dérange pas Consignes Est-ce que des consignes avaient été données pour que personne ne vous dérange à votre lieu de travail Je ne sais pas. Quand on vous demande de vous reposer, lorsqu'on dit qu'on ne doit pas vous déranger, qu'est-ce que cela signifie Que vous devez vous reposer, non Je me repose. Mais ben, c'est ce que j'ai dit. Se repose mieux à domicile ou à son lieu de travail, s'il vous plaît Je me repose, je me repose. À votre travail Oui, mais on reçoit, on reçoit la personne dans son bureau que tu as, si tu as besoin de le recevoir. D'accord. Vous dites que vous étiez alité au moment des événements. Vous le confirmez quel événement Du 28 septembre J'étais malade. Vous avez dit que vous n'avez pas été au stade. Oui. Que vous étiez malade, c'est oui. ça j'étais malade. Donc si vous n'étiez pas malade, vous seriez parti Non. Et pourquoi vous n'allez pas parti Pourquoi Pourquoi vous, seriez pas, vous ne vous seriez pas rendu au stade si vous n'étiez pas malade Je ne suis pas chargé de maintien d'ordre. Je vais poser la question autrement. Vous dites, vous n'avez pas été au stade. Parce que vous étiez malade, alité. Est-ce que vous ne vous seriez pas rendu si vous n'étiez pas malade Si vous étiez en bonne santé, est-ce que vous allez vous y rendre Ça, c'est si. C'est pourquoi je vous ai répondu. Ma mission n'est pas un maintien d'ordre. Eh, quelle différence faites-vous entre un garde-corps et un garde de camp L'aide du camp, c'est un tout du président. Il est là au sauveur du président. Et il le garde aussi. Toute personne qui est avec le président le garde. Non. Je veux plus de précision. Entre le garde-corps et l'aide de camp, qui est le plus proche du chef d'État Qui est Le plus proche du chef de l'État. C'est l'aide du camp et vous, vous êtes garde corps. Oui. Pendant que vous, vous étiez à votre bureau, comme vous dites, euh, le président était censé être où à ce moment-là Je n'ai pas compris. Pendant que vous, vous étiez à votre bureau, malade, alité, le président était où à ce moment ah, Le président, quand il est à la présidence, il est dans son bureau ou bien il entre dans sa chambre Non, je veux une précision. Il était où à ce moment je ne sais pas. Vous ne savez pas Oui. Vous avez dit qu'au moment des faits, vous étiez lieutenant. Vous le confirmez Lieutenant. Oui, vous le confirmez Oui. Et vous dites que eh, vous avez profité d'un avancement eh, par rapport, euh, bon, suite au décret qui a été, eh, comment on appelle, fait par euh, le président de la transition, le général Sekouba Konaté, vous le maintenez Oui. Vous dites que c'est un avancement général. C'est un, un, avancement général. De l'armée Affirmatif. Vous, vous êtes le lieutenant. Le capitaine Dadis, est-ce qu'il a bénéficié de cet avancement-là Puisqu'il est toujours capitaine. Hein. Je ne sais pas, il est là, vous pouvez le demander. c'est à vous je pose la question. Je ne sais pas. Et pourquoi, selon vous, il n'a pas bénéficié de cet avancement-là Selon vous est-ce qu'il était même à Conakry maintenant Qui Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissiez, vous pouvez un peu nous dire si vous connaissez les relations entre euh, le général Sekouba Konaté et le capitaine Dadis au moment des faits Quelle était la nature de leur relations Quel fait Quel moment de fait de quoi Avant le 28 septembre et même après, quel jugement faisiez-vous de la nature des relations entre Gédasek Konaté et le capitaine Moussa Dadis Kamara. C'était son ministre de la Défense, c'est sont eux qui montait et descendait ensemble. Relation extra-professionnelle, si ça existait. Je ne saurais dire cela parce qu'il est là, c'est sont eux qui montaient. On n'a pas vu de division entre eux pendant qu'ils étaient ensemble. D'accord. Au moment de votre accident, est-ce que vous étiez armé J'avais pas d'arme. Vous ne portez aucune arme oh, J'avais pas d'arme. Même pas une arme blanche non. D'accord. Et vous étiez où exactement quand vous avez fait l'accident là Je n'ai pas compris. Vous êtes où L'accident a eu lieu où point Qui peut point Oui, monter vers euh, la comment dirais-je euh, la radio, mais qui te romp point au centre émetteur Centre émetteur, effectivement. Dans le tourant, oui. D'accord. Une dernière question. Mais lorsque vous dites, je n'ai pas été au stade parce que j'étais alité, est-ce que cela voudrait dire que même si vous étiez en bonne santé, vous pas vous y rendre, c'est ça Je dis que ma mission n'est pas un maintien d'ordre. Je suis Charman, garde-corps. C'est la police et les d'Amérique qui sont concentrés de cela. En l'espèce, est-ce que vous n'auriez pas pu euh, agir comme l'a fait le colonel Chebro en disant qu'il s'est présenté au stade par devoir de soldat Est-ce que vous, le devoir de soldat ne vous anime pas, vous Est-ce que le devoir de soldat ne devrait pas vous amener au stade Ce que j'ai appris, les soldats reçoit les ordres et il exécute les ordres. Si tu n'as pas d'ordre, tu n'as pas droit à, agir ainsi. Et si tu dois le faire, tu dois demander consigne. Donc, hein, vous seriez rendu si on vous avait donné l'ordre de partir, non Vous dites Si on vous avait demandé de partir au SAD, on vous donnait l'ordre de partir au SAD, vous vous seriez rendu J'allais demander les consignes particuliers. Ah, ça, commence à se compliquer. Si votre supérieur hiérarchique ou même le chef d'État, à l'époque, vous ordonnait de vous y au centre, est-ce que vous allez partir Avec les consignes, j'allais partir. Vous seriez parti Avec les consignes particulier. D'accord. Vous voulez dire que le colonel Tchéboula a mal fait du Sirat, en un pas dessus l'autre je ne peux pas justifier cela. Non, je ne demande pas de justifier sa présence. Je dis simplement, lorsque le colonel Chebouno déclare que ce n'est pas devoir de soldat qui s'y est rendu, il n'avait pas d'ordre à lui donner, est-ce qu'il a mal fait de s'y être rendu Puisqu'il n'avait pas reçu d'ordre. Je n'ai pas de réponse pour cette question. Vous n'avez pas de réponse à cela. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur Marcel Guilavogui, je voudrais savoir, à l'arrivée de la commission internationale d'enquête exigée par euh, Ban Ki-moon, secrétaire général à l'époque des Nations Unies, est-ce que vous avez, vous avez, vous avez été invité par cette commission. Vous avez comparu devant cette commission d'enquête internationale. Je n'ai jamais vu une commission devant moi. Et la commission nationale. Et la commission d'enquête nationale, instituée à l'interne. Je n'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu. C'est à la gendarmerie que moi, les gendarmes et les juges de poule qui vont parler du 28 septembre. Ok. Je veux savoir, vous avez dit que vous avez fait 13 ans en prison. Et un règlement de compte. Je veux savoir, quand vous avez comparu devant le juge d'instruction, dans votre procès verbal du 3 novembre 2010. On ne vous a pas dit pourquoi vous avez été. Vous savez que vous confirmez qu'il y a eu des massacres, non J'ai appris. Il y a eu des massacres. J'ai appris qu'il y a eu. des morts. Moi, je suis détenu, on m'escorte, on m'envoie. Qu'est-ce que vous dites Je ne connais personne ici. Merci. Le tribunal l'appréciera. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui, le colonel euh, Claude Pivy a déclaré aux enquêteurs qu'au matin du 28 septembre 2009, il n'était pas au camp Alpha Yaya Diallo. Mais dès qu'il est revenu, il a eu l'information qu'il y a eu des violences au stade. Et les militaires lui ont cité les noms de ceux qui sont allés au stade. Vous, en votre qualité d'adjoint de monsieur, du commandant Abouakar Toumba Diakité, qui était le commandant de la garde présidentielle, quels sont les noms qui vous ont été cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade Je n'ai pas bien compris votre question. Mais... Quels sont les noms Est-ce que les Quels sont les noms que les militaires vous ont cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade du 28 septembre ah, Ça, monsieur le colonel Piwi de demander à cela. Moi, je ne connais pas. Vous, les militaires, ne vous ont donné aucun nom comme étant allé au stade je, n'ai jamais été au stade. Je n'ai pas dit que vous avez été au stade, mais vous, vous étiez quand même l'adjoint de Toumba lorsque vous avez eu l'information qu'il y a eu les violences au stade et que ce sont les militaires de la garde présidentielle qui s'y sont rendus. Est-ce que vous avez cherché à connaître quels sont les éléments de la garde qui sont allés au stade Je n'ai pas cherché parce que Toumba est là, il est chef, celui qui ordonne tout. Donc vous n'avez pas cherché à les connaître je n'ai pas cherché, j'étais malade. Monsieur Marcel Guilavogui, dès les premières heures de la survenance des violences au stade, les informations selon lesquelles vous et le commandant Abouaka Sidiki dit Toumba, avaient été vus au stade ont circulé. Et le président Dadis dit avoir rencontré Toumba à cet effet pour en discuter. Est-ce que vous aussi, il vous a rencontré je n'ai pas rencontré le président Moussa Dadis Kamara sur le cas du 28 septembre. Donc, donc le président n'a même pas cherché à vous rencontrer Il n'a pas cherché. En tout cas, on ne s'est pas vu. Mais au moins, est-ce qu'il vous a appelé pour chercher à savoir quelle est votre position Je n'ai pas été informé. Non, ce n'est pas une information. Est-ce que le président vous a au moins appelé Non. Il ne vous a pas appelé. Alors, euh, est-ce qu'il vous avait donné au moins les instructions pour prendre toutes les dispositions en vue d'identifier les éléments qui sont allés au stade Je n'ai jamais reçu d'ordre dans le cadre du 28 septembre, à, travers le président Dadis. Ok. Mais est-ce qu'au moins le président a convoqué sa garde pour chercher à savoir qui est allé au stade, qui n'est pas allé Au moins, est-ce qu'il a convoqué sa garde au moins Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Est-ce que euh, la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer en masse avec les armes sans l'autorisation du président Le président se déplace avec sa garde. S'ils sont dotés d'armes, ils partiront avec leurs armes. Sans le président, est-ce que la garde avait l'habitude de se déplacer sans le président avec les armes Si la garde peut se... Je n'ai pas bien compris. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer avec les armes sans le président la garde présidentielle ne peut pas se déplacer laisser le président en place. Ok. Euh, est-ce que vous vous rappelez le 28 septembre 2009, avoir emprunté l'autoroute, être arrivé à Kamayen, arrivé en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et avoir garé à ce niveau. Est-ce que vous vous rappelez Ce n'est pas moi. C'est pas vous. Monsieur Marcel Guilabogui, le 28 septembre 2009, vous êtes sorti du camp Alfaya Diallo avec les camions, les pick-up et les hommes habillés en béret rouge, armés. Où êtes-vous allé Ça, ce n'est pas moi. Encore, ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilabogui, le 28 septembre 2009, Très tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec le commandant Abakar Sidiki Diakité dit Toumba. De quoi avez-vous parlé Reprenez la question, s'il vous plaît. Le 28 septembre 2009, tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec Toumba Diakité. Au cours de cette rencontre, de quoi vous avez parlé Si on s'est rencontré en 2009. Oui, le 28 septembre 2009, le matin. Ça, c'est pas moi. C'est pas vous. Moi, j'étais dans, dans mon, j'étais malade. C'est pas moi. C'est pas une infraction de rencontrer Toumba ce matin-là. Vous n'étiez pas seul. Je vous rappelle, il y avait Feu Macambo, il y avait Georges, il y avait Théodore. Vous n'êtes pas allé le rencontrer seul. Non. Vous ne vous rappelez pas. Et je vous rappelle que lorsque vous êtes venu le rencontrer, vous, Monsieur Marcel Gilabogi, vous lui avez posé le problème de l'association de la garde présidentielle à la gestion de la manifestation. Et lorsque vous avez posé le problème, Georges a précisé que les hommes sont déjà allés au stade infiltrer les manifestants. C'est Georges qui a fait cette précision. Devant vous, lorsque vous vous avez posé à Toumba le problème de l'association de la garde du président à la gestion de la manifestation, vous vous rappelez ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est pas l'affirmation là. C'est pas moi. Vous ne vous rappelez de rien C'est pas parce que je ne me rappelle pas, mais je n'ai pas fait cela. Mais quand même, les jours qui ont suivi les événements, vous, étant l'argent de M. Abaka Diakité, quelles sont les dispositions que vous avez prises Au moins pour pouvoir identifier ceux qui sont allés au stade. Je ne dis pas le jour J, mais au moins les jours qui ont suivi. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition Comment peut-il prendre une disposition malade couché Je ne n'étais malade. Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment, puisque c'est la négation systématique. Je me limite là pour le moment. Euh, merci beaucoup. Euh, Monsieur Guy Lavogui, dans vos déclarations tout à l'heure, vous avez affirmé ici que euh, salir la garde présidentielle constituait un affaiblissement du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Kamara. En quoi euh, le fait d'imputer une quelconque responsabilité à la garde peut constituer un affaiblissement du pouvoir de M. Dadis Kamara Je n'ai pas bien compris votre question. Dans vos déclarations ici tout à l'heure, vous avez dit que on vous avait indexé, vous et d'autres personnes, et que c'était une façon d'affaiblir le pouvoir du président, parce que sans sa garde, le président n'est rien. Vous l'avez dit ici tout à l'heure, il y a moins de 45 minutes. En quoi le fait d'indexer vous et d'autres hommes pour être allés au stade peut constituer un affaiblissement du pouvoir du capitaine Je n'ai pas bien compris votre question. D'accord. Je passe à une autre question. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre à mes questions. Monsieur Guy Lavogui, vous avez dit ici à plusieurs reprises que vous êtes un militaire. D'après vous, quelle, quelle, était la philosophie de cette garde présidentielle Parce que tout à l'heure, à la question d'un de mes confrères, vous avez répondu que si vous aviez eu des injonctions écrites, vous, en tant que membre d'une garde présidentielle, vous vous seriez rendu au stade. Quelle était la philosophie de cette garde présidentielle je veux comprendre. Quel était votre état d'esprit Un garde-corps est fidèle à son président. Et d'accord, je respecte cette fidélité que vous avez envers votre président. Et d'après vous, sécuriser le président euh, peut, peut être, euh, on peut le considérer comme une façon d'aller mater une opposition à la candidature de ce président est-ce que le président peut donner l'ordre d'aller mater sa population Non. Non. Vous avez dit que vous vouliez sécuriser le président, vous vouliez sécuriser son pouvoir. Et ce qui s'est passé ces jours-là, c'est qu'on est allé mater systématiquement des personnes qui ne voulaient plus le pouvoir du président Dadis. Du moins, on ne voulait pas de son pouvoir à vie. On voulait qu'il mène une transition. On ne voulait pas de lui comme un président démocratiquement élu. Et vous, vous affirmez ici que vous vouliez le sécuriser à tout prix, par tous les moyens. Autre question Oui, c'est la question, Monsieur Guy Je n'ai pas compris. En quoi consiste la sécurité d'un président, d'après vous S'il vous plaît. Sécuriser un président, c'est mhm. de se sécuriser sa, mhm. pensée elle-même et le président lui-même. Je n'ai pas compris. C'est de sécuriser le président en cas de danger contre lui. Et contre son pouvoir aussi Sécuriser le président constitue à protéger son pouvoir ou protéger sa vie. La garde présidentielle, c'est sécuriser le président de la République. D'accord. Monsieur Guy la garde présidentielle, après les événements du 28 septembre, a-t-elle fait l'objet d'enquêtes en interne, non seulement de la part du président, ou en tout cas d'une structure qu'il aurait mis en place pour effectuer des enquêtes, ou alors de la part de, la commission d'enquête nationale que le président a mis en place, est-ce qu'on avait vérifié vos armes, vos munitions Est-ce qu'on avait vérifié ceux qui étaient, ceux qui s'étaient réellement rendus au stade Moi, je n'aurais jamais reçu une commission envers moi pour cela. Même pas d'enquête en interne. Pourtant, il a mis en place une commission d'enquête nationale qui a eu trois mois pour faire son travail. Même au sein de vos unités, il n'y a pas eu de commission, de commission interne pour vous entendre et savoir qui était au stade ou pas S'il y a eu commission, regardez dans les fichiers s'ils si ont fait allusion à Marcel. Oui, mais euh, monsieur Marcel Villagoyi, voyez-vous, vous, vous êtes inculpé euh, d'assassinat, de complicité, d'une panoplie de chefs d'accusation. C'est vous qui êtes là, par devant le tribunal criminel de première instance de Dixine. Donc c'est à vous que je m'adresse parce que euh, on estime euh, l'ordonnance de renvoi estime que vous étiez impliqué dans cette affaire. Donc, c'est pour cela que légitimement, moi, je ne m'adresse qu'à vous ici. Et vous étiez un garde, vous étiez un agent de la garde présidentielle. Je vous, je vous pose la question. Vous dites alors que vous ne savez pas. Est-ce que vos autres camarades ont fait l'objet d'enquête si vous, vous n'avez été nullement mêlé, mêlé à toute cette affaire-là Je ne sais pas, parce que je n'ai pas, moi, j'ai pas vu cette commission. Ok, merci beaucoup, Monsieur Guilavogui. Monsieur Guilavogui, vous avez dit ici que plein de gens disent des choses sur vous, affirment vous avoir vu au stade. On parle de Moussa Cheboro Kamara, on parle de, de, Jean, Monsieur Jean-Marie Doré, on parle de Monsieur Lucien Nifal. Toute une panoplie de gens dit vous avoir vu au stade. Moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que vous, vous, votre visage était connu du grand public guinéen est-ce que vous apparaissiez à l'époque, lors de vos parades, parce que le président Dadis faisait beaucoup de parades, où il venait avec sa garde présidentielle, est-ce que vous apparaissiez à visage découvert lors de ces parades-là Je n'étais pas être du camp, je ne m'affichais pas sur euh, la télé ou quoi, ça, D'accord, ça veut dire que votre visage n'était pas, d'après vous, votre visage n'était pas connu du grand public donc on ne saurait trouver d'image où vous, Monsieur Marcel Villavogui, on vous reconnaît formellement comme étant de la garde présidentielle. D'accord. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je n'étais pas aide du camp qui pouvait s'arrêter derrière le président. Vous avez dit ici également, Monsieur Villavogui, que ceux qui, vous citent comme faisant partie de ceux qui ont participé aux exactions, vous citent parce qu'ils étaient contre le pouvoir du président Moussa Dadis Kamara. Mais euh, dans ce cas, si on fait une analyse tout de suite très rapide, qu'en est-il alors de M. Moussa Kegoro Kamara qui n'a jamais été contre le pouvoir du président Moussa Dadis Kamara C'est vous qui le dites, mais Tegoro <laughs> n'a pas donné une affirmation correcte pour ma présence au stade septembre. Bon, c'est pas moi qui le dis, monsieur Guilavogui. Je le tire simplement des déclarations que vous avez eu à faire ici en ce 17 octobre 2022. Je, vous remercie, monsieur le président. Merci bien, monsieur Marcel. C'est pas hein. Euh, monsieur Marcel à une question d'un confrère, vous avez dit que vous avez deux armes. Euh, mais ce qui m'a, ce qui a attiré mon attention, je veux savoir, euh, est-ce qu'il y a un acte administratif, en tout cas au niveau de votre hiérarchie, qui pouvait acter la remise, la dotation de ces armes. Je n'ai pas vu un acte. Il n'y a pas d'acte. Je n'ai pas vu. Non. Vous, on vous a doté d'armes et de munitions. Je veux savoir s'il n'y a pas d'acte. Lors de la remise, si on vous a remis comme ça, sans papier, vous n'avez pas fait de mention quelque part que vous avez reçu des armes, vous avez reçu des munitions. Je n'ai pas fait. Vous n'avez pas fait. Est-ce que c'est de la même manière que tous les membres de la garde présidentielle recevaient aussi des armes et des munitions ah, Je ne sais pas. La manière dont, pour moi, passé, c'est ce que je connais. Bon. Est-ce que lorsqu'on vous remettait ces armes, on vous a appelé dans un bureau, on vous a remis à vous seul, ou c'était devant toute la garde présidentielle, on est venu faire une dotation en public c'est le général Sekouba Konati qui a divisé ses armes en deux. Il a donné une partie pour le président Dadis et une partie pour, lui-même. Donc, Toumba a distribué les armes. Ils m'ont envoyé l'arme. et dit que ça, c'est ce que le président a envoyé. C'est Kadhafi qui a envoyé les, armes. Comme c'est pas trop, donc ils ont distribué. C'est comme ça. J'ai reçu pour moi. Avant ces armes, vous aviez d'autres armes Avant ces armes, je n'avais pas d'armes. Vous n'avez pas d'armes Oui. Donc, en ce qui concerne l'utilisation des armes, là, les munitions, comme on vous a doté deux armes avec des munitions, vous pouvez les utiliser sans contrôle, sans aucune euh, vérification Moi, je n'ai jamais tiré à ces armes. Non, je n'ai pas dit que vous avez tiré. Mais est-ce que vous pouvez tirer utiliser ses armes et ses munitions sans que l'hérarchie nous soit informée. Parce qu'il n'y a pas d'acte pour dire qu'on vous a donné tel nombre d'armes et tel nombre de munitions. Un militaire n'agit pas sans ordre. Non, je ne parle pas de ça. Vous, vous avez reçu des armes, vous avez reçu des munitions. Il n'y a pas eu d'acte pour matérialiser cette dotation. Cela veut dire que tous les membres de la garde présidentielle de Moussa Dadis ont été dotés de la même manière. C'est ça que je veux savoir. Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas hmm. Le tribunal en tirera les conséquences. Merci bien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Guy quel était votre rôle particulier au sein de la garde présidentielle C'était de rendre la sécurité au président. En quoi faisant particulièrement Vous étiez quand même l'adjoint. C'est le garder. Est-ce vrai que vous étiez l'adjoint de Toumba J'étais garde-corps. Donc vous n'étiez pas l'adjoint de Toumba Il n'y a pas un acte. Dans les faits, après Toumba, qui euh, donnait des ordres Qui donnait les ordres Oui. C'est celui qui donnait les ordres, dans les écrits si Toumba n'est pas présent au sein de la garde présidentielle, puisque c'était lui le responsable, qui donnait des commandements s'il n'est pas là, à sa place Le plus gradé présent donne les ordres. Le plus Le plus gradé. Et c'était qui ah, il, y avait, beaucoup de personnes qui étaient plus gradées. Les Makambo étaient là aussi gradés. Oui, mais qui exactement J'étais là aussi. Je peux donner aussi des ordres. Est-ce que c'était vous qui donniez des ordres à l'absence de Toumba, oui ou non Je peux donner des ordres à son absence. Et donc ça veut dire que vous aviez donné des ordres, une fois au moins Pas une fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. D'accord. Est-ce que au sein de la garde présidentielle, vous aviez vos hommes, une troupe Personnel Bah, peut-être oui. Non. Alors, est-ce qu'il y avait un groupe que vous, vous commandiez au sein de la garde présidentielle Il n'y avait pas un groupe particulier pour Marcel. Il n'y avait pas de groupe particulier pour Marcel. Alors, Expliquez-nous un peu, lorsqu'on parle de groupe, de section ou je ne sais quoi, euh, au sein de la garde présidentielle, comment est-ce que c'était organisé Je n'ai pas de réponse pour cette question. Pourquoi Vous n'avez pas de réponse Parce que je n'ai pas de réponse. Mais vous étiez quand même au sein de cette garde présidentielle et vous étiez un homme influent de cette garde présidentielle, n'est-ce pas Selon vous Non, pas selon moi. Moi, je ne vous connais pas, je ne vous connaissais pas et je ne vous connais même pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous ne trouvez pas que vous devriez fournir un peu plus d'efforts pour la manifestation de la vérité C'est ma vérité, la vérité que je suis en train de vous dire. D'accord. Alors, est-ce que le 27, vous avez communiqué avec quelqu'un de la garde présidentielle c'est-à-dire la, veille du 28 septembre. Je ne me souviens pas. Mais vous vous souvenez avoir subi un accident de circulation le 21 Vous étiez avec qui le 27 septembre Je ne me souviens pas. Vous étiez seul je ne me souviens pas. Vous étiez avec le médecin Je ne me souviens pas. Votre épouse vous a-t-elle rendu visite le 27 Je ne me souviens pas à la date que vous êtes en train d'indiquer comme ça. Quelle date Vous dites le 27 D'accord. Avez-vous mangé le 27 Non. Vous n'avez pas mangé J'ai pas pu. Le 27, je n'ai pas. le 27, je ne me souviens pas vous étiez à jeun Un problème de jeûne. Je ne sais pas, je sais pas si j'ai fait quelque chose. Je ne me souviens pas de la date du 27. Mais vous étiez malade Affirmatif. Vous prenez vos produits tous les jours dites. Vous preniez vos produits tous les jours Un malade doit prendre ses produits. Vos médicaments. Oui, il a compris, il a compris. En réponse, vous dites, s'il vous plaît. Un malade qui est prescrit, tu a tes produits, il faut que tu les prends. Oui, ça, on sait. Merci beaucoup. Mais vous, est-ce que vous aviez pris vos médicaments ce jour Je ne me souviens pas. Wow. D'accord. Le 28, est-ce que vous avez communiqué avec quelqu'un Non. Non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un Je ne me souviens pas si je me suis vu avec quelqu'un. Ma télé était allumée, j'étais couché. Je regarde. Est-ce que vous aviez un téléphone portable Un téléphone personnel Oui, j'avais un, un téléphone. Donc, le 27, vous n'avez pas communiqué avec quelqu'un je n'ai pas communiqué, je ne me souviens pas. Non, vous, avez bien dit, vous n'avez pas communiqué avec quelqu'un. Je, je me souviens, je me souviens pas. Parce que la date 27... Le 28. Je, non. D'accord, le 28. Est-ce que vous avez communiqué avec quelqu'un Non, je ne me souviens pas. D'accord. Le 28, est-ce que vous avez mangé Le 28, si j'ai mangé Oui. Ah, je prenais un peu de la bouillie au moins. Qui vous a apporté de la bouillie C'est ma femme qui m'envoie de la bouillie. Mais pourtant, vous dites que vous n'aviez vu personne, ni le 27, ni le 28. Non, vu personne. C'est pas ma femme. C'est une personne ah, Non. Dans le sens des dossiers que nous sommes. D'accord. En dehors de votre femme le 28, qui est-ce que vous avez pu rencontrer Ou avec qui est-ce que vous avez pu communiquer par téléphone, ne serait-ce que par téléphone Je ne me souviens pas, maître. Est-ce que vous avez pris vos produits le 28 Je ne me souviens pas de la... Je me souviens pas. Ça fait longtemps que je suis en prison. D'accord. Vous n'avez pas rencontré le président d'Addis le 27 Il est là non, c'est à vous que je pose la question. Je n'ai jamais rencontré le président d'Azis. Je ne me souviens pas. Je me souviens pas. D'accord. C'était quand la dernière fois que vous l'aviez rencontré Avant votre, euh, votre maladie Ah, ça c'est... ça c'est Une semaine environ C'est une question. Je ne peux pas vous donner une date exacte ou bien de temps exact pour cela. D'accord. Est-ce que quelqu'un vous a informé que euh, Toumba vous cherchait, puisque c'était lui le responsable de la sécurité présidentielle et que vous, vous étiez l'adjoint, ou est-ce que le président Dadis, qui sait que c'est vous l'adjoint de la garde présidentielle, euh, a cherché à savoir ce qui n'allait pas, ce qui avait fait que euh, vous n'étiez pas présent Moi, c'est ici que les gens parlent de Sarama. Le président Dadis m'a jamais parlé de 28 septembre ou autre personne Non, je ne parle pas du 28 septembre. Est-ce que le 21, vous avez vu le président Dadis Je ne me souviens pas. Le 22, les jours suivants, est-ce que vous l'avez vu Jusqu'au 27 je ne me souviens pas. Mais c'était votre président, Marcel. Oui, mais moi j'étais malade. Vous étiez chargé de la sécurité présidentielle. Oui, mais je ne suis pas... si je suis, si Toumba est là, la sécurité du président est là. Est-ce que quelqu'un ne vous a pas dit, euh, le président veut savoir ce qui ne va pas parce que vous n'êtes pas présent Est-ce que quelqu'un ne vous a pas informé Non, personne ne m'a informé. Est-ce que le président vous a appelé pour chercher à savoir ce qui n'allait pas Non. C'était votre oncle, non Ou c'est votre oncle Je n'ai pas compris. C'est votre oncle, non, le président Tadis c'est mon, mon oncle. Il devrait s'inquiéter. Vous devriez être en mesure de savoir que oui, mon oncle, au-delà du fait qu'il soit président, mon oncle qui a fait en sorte que je suis compté parmi les éléments de la garde présidentielle, cherche à savoir ce qui ne va pas parce qu'il ne me voit pas. N'est-ce pas, pas Je n'ai pas pensé ainsi, comme vous pensez. Quelqu'un non plus ne vous a pas informé qu'il vous cherchait ou qu'il cherchait à savoir ce qu'il n'allait pas. D'accord. S'il m'appelait, j'allais partir. D'accord. Où est-ce que vous étiez à l'IT Vous étiez admis où Votre lit d'hôpital, c'était où Au camp Ou bien c'était à la maison ou à la clinique Après la clinique, au service. Au service. Donc c'était pas aussi grave. N'est-ce pas C'était grave, c'est pourquoi j'ai choisi le service pour, ne pas être dérangé par... Oui, mais si c'était grave, les médecins vous, auraient retenu à, à la clinique, n'est-ce pas Je ne sais pas. Non, vous devez savoir. Vous aviez le rapport, non, médical Je vous ai dit que j'ai donné c'est un document à mon avocat laissé qui m'a dit qu'il a déposé au niveau des juges de pôle. D'accord. Moi, je suis un détenu, je ne marche pas, je ne peux, pas, peux pas contrôler tout cela. D'accord. En dehors de ces documents, est-ce que le médecin, votre médecin, dont vous ne vous rappelez pas le nom, votre sauveur, ne vous a pas dit quelque chose, au moins, verbalement, ou bien vous a remis euh, les documents comme ça Tenez rentrez chez vous. Qu'est-ce qu'il vous a dit de particulier des conseils de, des conseils de ne pas faire de mouvements, de rester tranquille, de ne pas beaucoup parler, de rester cool, parce que la langue est cousue pour ne pas déranger jusqu'à la régénération des cellules. C'est la langue est... D'accord. Euh, vous mangez quoi C'est la bouillie que je prenais. À part la bouillie, c'était quoi pas d'autre. Et qui vous donnait de la bouillie Mon épouse. D'accord. tout m'a dit que vous étiez au courant de ce qui se préparait la veille du 28. Il l'a dit lors d'une interview en 2010. Tout le monde est là, et la confrontation. Comment il a su que je suis au courant de cela Vous étiez présent lorsque des décisions étaient en train d'être prises sous l'autorité du président d'Addis, n'est-ce pas Non. Des décisions avaient été prises, n'est-ce pas Je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. Personne ne vous a appelé, puisque, comme vous le dites, vous n'étiez pas là-bas. Personne ne vous a appelé par téléphone pour vous dire, tiens, euh, monsieur l'adjoint de Toumba, euh, voilà des dispositions qui ont été prises. C'est ici que j'apprends à votre bouche. Moi, je n'ai jamais été contacté par une personne pour me dire que qu'on a préparé qui que ce soit. Il y avait des antécédents entre vous C'est un vrai Un frère Oui. D'accord. C'est les anciens. C'est les anciens que nous dans l'armée. D'accord. Donc vous étiez en parfaite relation, en bonne relation. Oui, parfaite relation. Nous, on les a trouvés au Calfaya. J'étais, ils faisaient les cours, d'officier. D'accord. On se saluait. On, se mettait en garde à vous pour eux. D'accord. Il dit que vous a vu au stade. Selon lui, avec plusieurs versions. Non, pas avec plusieurs versions. Ça, c'est selon vous. Il vous connaissait, vous le connaissiez. Pour preuve, vous venez de dire tout à l'heure que c'était des anciens, et donc, euh, voilà, vous avez parlé de beaucoup de choses tout à l'heure. Donc ça veut dire que vous, vous connaissiez. Même de dos, il peut vous reconnaître, n'est-ce pas Il est de 93, il est de 2001, c'est un ancien. C'est ce que je dis, vous vous connaissiez. On se voit. Voilà, vous vous voyez régulièrement. Non. Parce qu'il avait son bureau au stade, euh, euh, disons, j'allais dire, au camp, Alpha On ne se voyait pas régulièrement. D'accord. Alors, quand est-ce que vous aviez repris service auprès du président Dadis Après votre euh, maladie Une semaine, deux semaines après Je ne me souviens pas. Mais vous avez repris service, c'est ça oui. auprès de Dadis Quand j'ai retrouvé un peu la santé, j'ai hmm. continué le service. D'accord. Est-ce que c'était euh, avec Toumba ou bien Toumba n'était plus là Comment Toumba n'est pas là Non, je je parlais de la garde présidentielle. Après votre euh, convalescence, est-ce que, en reprenant le service, vous avez trouvé Toumba où il n'était plus là, auprès du président Tatis. Moi, je ne comprends pas votre question, maître. Vous avez repris, oui ou non, vous aviez repris, oui ou non, service dans les rangs des chargés de la sécurité présidentielle à l'époque, après votre convalescence. Oui ou non Oui. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé que Toumba était là, toujours auprès du président Dadis Toumba n'est pas toujours président, devant le président. Il était toujours là. Il n'est pas toujours à côté du président. non, comprenons-nous. Vous, comprenez très bien. Ce qu'il veut savoir, je vais vous aider, maître. Je hmm? comprends très bien. vous avez repris le service, est-ce que M. Toumba était toujours à côté du président Dadis ce qu'il veut savoir. Non. Elle n'était plus là. Vous, vous avez continué à être là, n'est-ce pas Pas être là, à rendre service. D'accord, je comprends, à rendre service. Pourquoi Toumba a été écarté et vous, euh, tout de suite, euh, vous avez continué à servir auprès du président Dadis Toumba écarté, je ne suis pas au courant si tout Toumba était écarté. Mais c'est vous qui venez de dire tout à l'heure qu'il n'était plus là. Oui, écarté, il n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il est écarté. D'accord. Est-ce que vous en savez quelque chose Pourquoi il n'était pas là C'est mon chef, je n'ai pas cherché à savoir. Je ne sais pas s'il a d'autres services à faire. Mais raison de plus, c'est votre chef. Donc vous devez chercher à savoir pourquoi il n'est pas, là, il n'est pas là ou il n'est plus là. Je n'ai pas cherché. Wow. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fini La défense pour les questions. Monsieur le Président, je peux boire de l'eau S'il vous plaît. Il est en train de boire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel. Monsieur Marcel Glavouri. Vous. C'est bon, Monsieur Marcel, on peut continuer Oui. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Glavogué, vous confirmez là que vous êtes militaire de formation Oui. Bien. Est-ce que, de par le passé, vous avez une fois constaté un militaire procéder au maintien d'ordre Non. Le maintien d'ordre ne relève pas de l'armée, c'est ça, non Oui, l'armée, oui. Bien. Donc le maintien d'ordre relève exclusivement de la police et de la gendarmerie. C'est ça, oui ou non Affirmatif. Bien. Vous, vous êtes euh, conducteur de char et vous avez été affecté à la garde présidentielle. Est-ce que votre rôle, qui est de protéger le président dans tous ces mouvements, un jour, vous vous êtes permis, vous, en tant que garde présidentielle, de vous déplacer avec un cortège sans le président, de par le passer non, non. Ça veut dire que vous, vous déplacez avec le président, vous revenez avec lui. Affirmatif. Sauf si vous n'avez pas été commis. Et là, vous restez sur place, c'est ça, non si on, doit, si on doit se déplacer avec la garde présidentielle, c'est sur l'ordre du président. Du président, bien. Euh, vous vous rappelez que le président avait effectué un déplacement sur le Fouta Vous vous rappelez de cette date vous dites, maître, est-ce que vous vous rappelez que le président avait effectué un déplacement sur l'abbé le 26 septembre 2009 Avant mon, accident, on et, je préparais pour l'abbé. Est-ce que vous, vous étiez avec lui à l'abbé Je n'ai pas pu partir parce que j'étais malade. Parce que vous étiez malade Oui. Si vous étiez en bonne santé, vous serez là quand même ce jour-là, oui ou non Obligatoirement. Obligatoirement. Oui. Mais vous n'avez pas été parce que vous étiez malade. Oui. Bien. Et ce qui a fait également, pour ne pas que le président soit informé de votre état, vous êtes un peu éloigné du service. C'est ça, non Affirmatif. Mais vous étiez au camp, à votre domicile. J'étais pas au domicile, mais au service. Au service. D'accord. Donc, vous avez un bureau là, un bureau au camp au cas Alphaya, c'est ça ou bien au cas Samouri Il y a un bureau, il y a, au cas il y a une chambre de repos. Il y a une chambre de repos Oui. Où vous étiez Oui. Mais vous n'avez pas voulu informer le président pour ne pas que qu'il soit vraiment inquiet de, de votre état de santé, c'est ça non Affirmatif. Bien. Parlez un peu de vos liens, parce qu'on est en train de dire là, oncle, oncle, oncle. On voudrait savoir. Ce lien donc, c'est du fait de l'histoire ou parce que votre maman est camarade ou une, ou une soeur ou une cousine de Dadis De M. Dadis, excusez-moi. Bien, merci. Je dis à tous les guerriers, Kono, Manon, oncle, c'est ce que nous avons trouvé à nos ancêtres. Donc, du fait de l'histoire, vous les, appelez Tous les, tous les Thomas de la Guinée je sais que c'est en Guinée seulement qu'il y a les Thomas, mais leur oncle principal, les guerriers, les Conons et les Mano. Merci bien. D'accord. Euh, venons un peu par rapport aux armes dont on parle. Parce qu'on dit là que vous avez été doté de deux armes. Vous confirmez cela Oui. Bien. Est-ce que d'habitude, ou bien même euh, le, nombre de, de gardes présidentiels qui étaient là, on avait obligé ou soumis à un de vous de signer un document ou de décharge contre la remise de ces armes. Je n'ai jamais assisté à cela. Vous n'avez jamais assisté à cela Oui. La remise a été de façon informelle, sans aucun décrit. C'est ça, non Pour moi, c'est ce que je sais. Bien. Lorsque vous étiez... <coughs> on peut continuer Lorsque vous avez été interpellé, est-ce qu'on vous a présenté un rapport balistique Parce qu'après tout, vous avez dit qu'on a récupéré les armes. Est-ce qu'on vous a présenté un rapport balistique qui dénote que dans la journée du 28 septembre, ces armes ont tiré Est-ce qu'il y a eu un rapport balistique lié aux deux armes que vous détenez J'ai jamais, jamais vu ça. Cela n'a pas été fait. Est-ce que devant le juge d'instruction ou le pour le juge d'instruction, un tel rapport vous a été présenté Non. Non. Bien. Je veux également savoir, vous faites savoir au tribunal, votre accident que vous avez subi. Et nous avons reçu quand même une lettre réponse de cette clinique, qui est la clinique Pasteur, la clinique Ambroise Paris, je voudrais dire, qui atteste que effectivement vous y étiez dans la nuit, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2009. Est-ce que vous étiez obligé, après les soins, de rester Est-ce que vous étiez obligé de rester dans la clinique Je n'étais pas obligé. Vous n'étiez pas obligé Oui. Est-ce que vous êtes également obligé de connaître le nom du médecin traitant Non. Parce que vous êtes adressé à une institution médicale. Non. Oui ou non C'est à une institution médicale que vous êtes adressé, oui ou non Moi, j'ai été déposé et j'ai reçu les soins. Peu importe euh, de qui les soins sont venus. Oui ou non Je n'ai pas cherché à, savoir. L'idée là n'est pas venue de moi. L'essentiel que vous recouvrez votre santé. Oui. C'est ça, non Oui. Bien. Est-ce que, en étant malade, vous avez la possibilité, ce jour-là, de sortir de votre bureau où vous étiez pour vous rendre euh, à n'importe quel lieu Non. Parce que, on vous a interdit, oui ou non Oui. On vous a interdit tout mouvement Oui. On vous a interdit de ne pas parler Oui. Bien. Euh, ces gens, ces témoins dont on parle, principalement M. lossé Monsieur M. Euh, est-ce que vous, vous les avez une fois vus face à face, comme tel Moi, c'est à la télé que j'ai vu ceci-là. Je n'ai jamais, eu un rapport personnel avec eux. Donc, si ce n'est pas sur les médias, ils ne connaissent même pas qui est Monsieur Marcel ou vous, vous ne les connaissez pas, qui sont M. Euh, euh euh, faisant et autres. Oui ou non Oui. Donc ceux, les médias vous ont permis de les, connaître. Affirmatif. Bien. Dans la déclaration de, de M. Diamakan, il a dit que pour ces événements, il est, nécessaire de demander M. Masser Gilavogui, je suis en train de se faire sortir, Voilà. Il dit, je ne peux pas vous dire les noms des gens qui sont partis au stade parce que j'étais loin d'eux. Mais il serait nécessaire de demander Marcel, Toumba, Tcheboro, Pivi et Issa qui étaient ministres des conflits à l'époque. Et là, il y a une des questions du parquet. Vous avez dit que M. Monsieur, monsieur Diamakan a été l'un de vos formateurs en une semaine. Vous confirmez cela, non Il a été Un de vos formateurs en une semaine. Oui, il est venu donner ses mots et il est parti dans son service à Nomboa. Est-ce qu'en une semaine, vous pouvez connaître un élève ou en tout cas un élément que vous formez en une semaine Ça vous permet de connaître Et surtout, vous étiez en groupe, je crois, un groupe de jeunes militaires qui étaient formés. Est-ce qu'en une semaine, vous pouvez connaître quelqu'un proprement dit Cela dépend. Parce qu'ils sont en train de dire que M. Diamaka, puisqu'il vous a formé, on, était élève, on était élève assis sur les bancs, il a et après ça. Donc il n'était pas obligé de vous connaître mieux. Ah. Donc est-ce que ces déclarations qui ont été dites là, ou dites là, je voudrais dire, ne sont pas de nature à vous salir simplement parce que vous étiez de la garde présidentielle Peut-être c'est cela qu'il a pensé. Bien. Euh, venons un peu par rapport à vos responsabilités lorsque vous étiez de la garde présidentielle. Est-ce que M. Moussa Dadis Kamara ou M. Sekba Konate avait pris un acte vous nommant euh, le chef ou l'aide de cas adjoint de, du président Moussa Dadis Kamara Ça n'a pas été fait. Vous étiez là de par les faits, simplement, parce que vous avez été approché en tant que garde présidentiel, oui ou non Oui. Est-ce que vous avez une fois été nommé par un acte officiel Pas d'acte. Pas d'acte. Donc ça veut dire que vous n'avez jamais été l'adjoint de M. Toumba Diakité Jamais. Jamais. Bien. Ce jour, le le 28 septembre 2009, vous étiez à la maison, euh, au bureau, je veux dire, excusez-moi, vous étiez au bureau couché, malade. Est-ce que vous aviez la possibilité de prendre une voiture, de prendre une équipe, vous rendre au stade pour aller, même si c'était simplement pour aller visiter. Est-ce que vous avez cette possibilité Non. Vous n'avez pas cette possibilité Non. Est-ce que vous êtes rendu à la clinique Ambroise Paris Non. Vous n'êtes pas rendu là-bas Du tout. Bien. Lorsque vous étiez à l'enquête préliminaire, parce qu'ils sont en train de dire que vous avez cité des noms, est-ce que cette enquête était sérieuse ah, là où j'étais, j'étais... Parce que enquête sérieuse, c'est lorsque vous êtes assisté d'un conseil au moins. Est-ce que vous étiez assisté d'un avocat Je n'ai jamais été assisté à un avocat, sauf devant là-bas. C'est là vous avez été assisté par un avocat. Oui. Bien. Et ce qui a donné la possibilité à ceux-là qui vous interrogeaient de vous infliger toutes sortes de tortures, oui ou non Torture extraordinaire. Extraordinaire. Et pour vous sauver la peau et la vie, vous vous êtes permis de dicter des noms juste parce que vous devez vous sauver la peau, oui ou non Affirmatif. Affirmatif. Bien. Euh, est-ce que à la clinique Ambroise Paré, on vous avait remis un acte Un acte médical à la fin de vos séjours là Bon, je ne me souviens pas parce que j'étais alité. Un rapport médical, je veux dire, un rapport médical, euh, est-ce qu'on vous avait remis Ah, je suis militaire, l'affaire de rapport médical, là, je ne me suis pas intéressé, mais les ordonnances, les papiers, avec, ce euh, c'est quoi, bon, eh, la radio, en tout cas, madame m'a dit qu'ils ont fait la, radio comme ça, voir ma poitrine, comment ça s'est passé. J'ai su ça après. Mais à l'instant où j'étais, je n'ai pas cherché à connaître ça. Bien. Est-ce que vous, particulièrement, monsieur Marcel, vous aviez des hommes à vos commandes hein, sur votre responsabilité, des militaires, qui étaient détachés et que vous aviez la charge de les diriger Est-ce que vous avez ces ans moi, je suis garde-corps. Comment je peux avoir... Je suis garde-corps. Donc, vous êtes, d'ailleurs, vous faites partie de ces hommes qui doivent garder le président. C'est ça, non est garde-corps, on dirige cette garde. Bien. Est-ce que vous avez instruit à des gens, des jeunes militaires ou même des militaires comme vous, dans le but de se rendre le 28 septembre 2009 au stade Non. Est-ce que cela vous ressemble d'ailleurs Cela ne ressemble pas à Marcel. Bien. Parlons un peu de ce qu'on a appelé la baptême de feu là. Parce que c'est chez nous souvent on, parle de baptême de feu. Lorsque vous prêtez serment nouvellement, allez, vous allez votre première audience. Est-ce que vous avez une fois été en guerre Je n'ai jamais participé à une guerre. Jamais. Jamais. Bien. Est-ce que vous avez une fois participé à un métier d'ordre également Jamais. Parce que ça ne relève pas de votre prérogative d'ailleurs. Je vous remercie pour le Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Euh, Monsieur Marcel euh, Bilavogui, vous confirmez que le 28 septembre, vous étiez alité à la maison n'est-ce pas Audit J'ai dit, vous confirmez que le 28 septembre, vous étiez alité à la maison. Pas à la maison, mais au service. Au service, très bien. Dans un, comment dire, dans une chambre aménagée. Est-ce que, en étant alité, vous pouviez en même temps être au stade Il faut être en forme pour être dans les mouvements. Non. En étant malade. En étant malade, on ne peut pas faire autre chose que de s'occuper de sa santé. Vous avez dit que votre langue était sectionnée, n'est-ce pas Oui. Est-ce qu'en ce moment, vous pouviez parler au téléphone pour commanditer ou pour donner des ordres à un groupe d'aller au SAT Est-ce que c'est possible Je ne me suis pas intéressé. Par rapport à vos déclarations, vous avez répondu à une question dont ce passage m'a beaucoup touché, puisqu'on vous accuse que vous avez fait des déclarations en citant le nom de tel et tel. Vous avez répondu que oui, vous étiez sur la torture. Est-ce que vous confirmez cela Affirmatif, je confirme. Vous avez dit que c'était juste pour sauver ma tête. Est-ce que c'était vrai C'était vrai. Vous étiez à l'époque euh, assisté d'un avocat Pas du tout. Votre PV, ils l'ont lu avant que vous ne passiez à la signature Pas du tout. Ce qui me fait mal dans cette affaire, Monsieur Marcel, c'est qu'après tout, vous avez fait 13 ans en détention préventive, n'est-ce pas J'ai fait 13 ans en prison, oui. Ma dernière question, puisque c'est clair, la responsabilité pénale, elle est personnelle. Est-ce que réellement, vous avez mis pied au stade ces jours-là À plus forte raison, commettre tout ce dont on vous acquise. Je n'ai pas été au stade. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, euh, Monsieur le Président. Maître David Biavogui, l'un des conseils de Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel, vous êtes né où à Conakry. Votre père vit Il est décédé, père son âme. Toute ma compassion. En quelle année En 2013, quand suis en prison. En 2013 Oui, il est décédé en 2013, j'étais en prison. Vous avez pu assister à son enterrement J'ai demandé, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas accepté. Il faisait quoi Il était gendarme de profession. Il avait quel grade Sous-lieutenant. Sous-lieutenant. Et votre mère Oui, ma mère vit. Elle est là, à Conakry. Elle fait quoi Elle est ménagère. Ménagère. Vous êtes... Euh, votre père, euh, en dehors de vous, y a, vous avez d'autres frères ou sœurs J'ai un frère et des sœurs. Vous êtes, euh, vous êtes euh, le premier fils ou le second Ou le dernier Je suis l'aîné. Tu es l'aîné. Ok. Votre père, il euh, vous a, il a suivi votre éducation avant que vous ne soyez dans l'armée Il a suivi une très bonne éducation à notre égard. Est-ce que vous avez bénéficié d'une affection parentale C'était mon ami. C'était votre ami Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé de servir sous les drapeaux Vous dites Quelle a été la source de votre motivation d'être euh, dans l'armée. J'ai aimé le corps pour défendre l'intégrité territoriale et la population. C'était en quelle année Le 1er août 2001 à Cancan. Et qu'est-ce qui, vous a motivé L'amour de servir l'État, sa population. Est-ce que l'amour qui vous a motivé de servir l'État et la population pouvait vous écarter de cet objectif Pas du tout. Est-ce que vous êtes capable de prendre une arme contre cette population pour laquelle vous avez juré de servir sous les drapeaux Non, je ne suis pas capable de faire ces actes pareils. Est-ce que vous êtes capable d'assassiner une personne Que Dieu nous en garde. Est-ce que vous êtes capable de violer Moi, violer violé. Je suis père de quatre enfants. J'ai des sœurs. Et j'ai une mère. Non. Est-ce que vous êtes capable de piller des biens Je ne suis pas un homme qui peut faire ses actes. Est-ce que vous êtes capable d'infliger des tortures à des personnes Non. Est-ce que vous êtes capable d'enlever des personnes Non, je ne suis pas de la gendarmerie ou de la police pour aller arrêter quelqu'un. Est-ce que vous êtes capable de séquestrer des personnes Non. Est-ce que vous êtes capable de vous abstenir de dénoncer une infraction que vous avez connaissance. Vous dites Est-ce que vous êtes capable de vous abstenir de dénoncer une infraction aux autorités dont vous avez connaissance Si, la question, quelqu'un a fait Si vous êtes informé d'un viol, d'un crime, est-ce que vous êtes capable de vous abstenir, de refuser de dénoncer aux autorités compétentes Si la possibilité, je les dénoncerai. D'accord. Est-ce que euh, l'armement que vous aviez, vous avez dit que vous déteniez euh, une arme PMAK et un pistolet, n'est-ce pas Oui. Est-ce que vous l'avez utilisé de façon illégale C'est de façon légale quand le président se déplace. Qui vous a donné ces armes C'est le général Sekouba Konaté, le président en passant par son ordre camp. Donc ça veut dire que vous aviez obtenu ces armes-là de façon légale. Pour moi, oui. Est-ce qu'on peut vous accuser de détention illégale d'armes On ne peut pas m'accuser parce que je suis militaire. D'accord. Parle-nous un peu de la prise du pouvoir. Parce que vous étiez un, membre actif du, CNR, euh, du CNDD à l'époque qui ont des acteurs qui ont conquis le pouvoir, dites-moi, est-ce qu'il y a eu effusion de sang lors de la prise du pouvoir ah, à, mon, sens, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu. Donc il n'y a pas eu effusion de sang pendant la prise du pouvoir par le CNDD à l'époque, n'est-ce pas Affirmatif. Est-ce que le crime que vous n'avez pas commis lors de la recherche du pouvoir, vous pouvez le, vous pouvez le commettre lorsque vous avez déjà le pouvoir en main. Non. Donc, si vous n'avez pas tué des individus, des populations ou même des militaires pendant la prise du pouvoir, ce n'est pas quand vous avez le pouvoir que vous allez commettre des crimes. Oui. Euh, revenons aux événements du 28 septembre. Vous êtes euh, tellement acculé que des recherches de pièces se font en catimini, mais que ça aboutit toujours à des, des documents qui plaident en votre faveur. Je veux parler du document dont le procureur a fait lecture tout à l'heure. Vous l'avez bien compris le contenu euh, J'ai entendu qu'il dit que le 21, le 20, le 21, que j'étais parti à la clinique. Je vais vous lire une partie de ce document qui a été adressé au procureur de la République ici présent par euh, le directeur général de la clinique Ambroise Paris, docteur Sa Nabil. Il dit ceci. Ainsi, nous vous confirmons son passage, c'est-à-dire vous, votre passage, dans notre clinique pour des soins dans la nuit du 20 au 21 septembre 2009. C'est le, le, directeur de la clinique qui le dit. Est-ce que lui, il ne confirme pas effectivement que vous étiez victime d'un accident et que vous y êtes passé pour des fins de traitement mais c'est une confirmation. Euh, il dit ceci aussi, que la qu'il s'agit bon euh, il dit voilà il dit il s'agit d'une facture pour hospitalisation portant sur un numéro de reconnaissance tant, tant, tant dont le montant indiqué pour une durée maximale d'une nuitée voire tableau récapitulatif mais le médecin confirme effectivement que vous avez été victime de fractures. Est-ce qu'une fracture peut être guérie en une semaine euh, Oui. Monsieur le Président, je n'ai jamais interrompu le parquet quand il parlait. D'accord. D'accord. Ok. Euh, ce document confirme donc votre passage au PM3, n'est-ce pas Je veux... Pas au PM3. Euh, comment À la clinique Ambroise Paris. Oui. Je veux revenir à votre audition au niveau du PM3. Monsieur Marcel, vous avez dit ceci que et vous êtes constant, hein, vous êtes constant, malgré les panoplies de questions, vous êtes toujours constant. Vous attendez la preuve contraire, et c'est votre droit de refuter l'accusation, de placer votre thèse au tribunal, de nous départager. Vous avez dit ceci. répondant à une question du pool des us d'instruction. Non. Ça, c'est au niveau de l'escadron. Il y a une mention. L'officier de police judiciaire dit ceci. Je vais vous lire. Hein. Au terme de nos investigations, mentionnons que le sieur Marcel Guilavogui, militaire de grade, lieutenant, classe 2001, a été l'un des proches, l'ex-chef de camp, l'ex-aide de camp du président Moussa Dadis Kamara. Il reconnaît sans ambiguïté avoir servi sous l'autorité du lieutenant Siriki Abubakar Siriki Diakite Ditumba. Il ne reconnaît pas s'être rendu le 28 septembre au stade du même nom pour le maintien ou la répression des manifestants. En conclusion, l'officier dit ceci. De nos investigations, il ressort que l'enquête n'a révélé aucun indice susceptible d'établir la participation du lieutenant Marcel Glavogui à la répression des manifestations du 28 septembre 2009 au stade du même nom. Ce faisant, nous avons établi ce, présent procès verbal en son encontre et à l'attention du pour des juges d'instruction. Est-ce que ce, document-là, la loi vous dit que ça fait foi jusqu'à inscription de faux. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose, un document qui va vous blanchir ça, c'est l'officier enquêteur qui l'a dit. Ah, c'est un document qui le parle. C'est eux qui ont fait leur investigation, les résultats, ils ont donné. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve en prison plus de 13 ans sans jugement. Ok. Vous avez dit ici, on vous a toujours demandé pourquoi vous n'avez pas produit de documents. Euh, vous avez toujours soutenu Effectivement, vous aviez remis les documents à l'époque à M. Morlaï, Maître Morlaï là, n'est-ce pas Affirmatif. Cela ressort également dans votre PV, le PV d'audition au niveau du PM3. Je vous lis. Joignons à la présente les documents médicaux fournis par le lieutenant Marcel Guilavogui pour justifier son absence dans les rangs les 23 et 28 septembre 2009. Ce sont les gendarmes qui le disent. Et il conclut par dire qu'il n'y a pas d'indice. Sur quelle base vous avez été donc poursuivi, selon vous Je ne sais pas. Revenons au témoignage. On vous a tellement accablé qu'il y a des témoins qui ont euh, déposé à votre charge et que vous êtes dans une euh, position de dénégation totale. Je commence par M. Sidiatouré. Il dit ceci, que c'est Marcel qui a continué à m'administrer des coups. À la question de savoir, à part Thiegoro, Tumba et Marcel, avez-vous reconnu d'autres agents au stade C'est le pool des juges d'instruction qui lui a posé cette question. Il dit ceci, n'étant pas familier à leur milieu, je n'ai reconnu que ceci. Même Marcel, c'est à la clinique Ambroise Paré qu'on m'a dit son nom. Sidi a dit qu'on m'a dit son nom. Est-ce qu'on peut tenir, on peut, on peut prendre ça pour argent comptant Selon vous On m'a dit. La cour, le, tribunal est là pour ça. Il va apprécier. Le lui dire ne peut pas tenir. Euh, revenons à M. Toumba Yakiti. Il a dit également que lorsque il était 12 heures, que quand il est allé voir Dadis, que vous avez commencé à dire, mon commandant, mon commandant, il ne vous a pas répondu. Et c'est en ce moment que vous avez pris votre, les éléments de la garde présidentielle. Vous êtes allé voir euh, le colonel euh, euh hein, oui, Sambaru, Sambaru Djamakan, qui vous a doté d'un camion, des armes, plus la troupe Numba. Il va plus loin il dit que c'est en ce moment que vous êtes parti et il a entre-temps donné des instructions à un certain Condé, Mohamed Condé, de ne pas laisser le président sortir, sinon ce dernier aurait affaire à lui. Et quelque temps après, il a constaté que le président n'était pas dans son bureau. Il est alors sorti avec le féticheur de Dadis, le nommé Formo. Il confirmait que vous n'êtes pas parti ensemble. Il est parti avec deux féticheurs, selon lui, du président Dadis. <coughs> Est-ce que à partir de là, vous qui êtes euh, euh, l'un des éléments de la garde présidentielle, votre supérieur hiérarchique dit que vous n'avez pas bougé avec lui pour aller au stade. Est-ce qu'à partir de là, il peut encore affirmer qu'il vous a vu au stade il a, il y a tellement, bon, je ne sais pas quelles, sont les, les, allégations de Toumba contre moi. Ici, quand il sera confronté avec moi, on en discutera. Mais moi, je n'ai pas été au stade. Justement. il, confirme lui-même que je n'étais pas avec lui. Je veux, je veux ressortir un peu... S'il vous plaît, maître. Oui. Cette phase, on va suspendre l'audience pour quelques instants. L'audience est suspendue. kon kay amadou baro senegal moy woné ciofelam ak andak jappalem muy président ousmane sonko kon kay bépp ndaw bu conscient bu xam li nga bëgg wala bu bëgg lu baax kon kay ousmane sonko ko ñu wara jappalé la mu jël réew mi afrique sigi